Comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir et n'oubliez jamais vos vaccinations. niveau vaccination, alors, Bintou, quel impact quand même peut avoir un agent infectieux sur la santé waaw comme niñ ko dit, ci magnéto bi dafa am ay maladies qui sont infectieuses. Ce que dañ leen di infectieuse que agent infectieux mën na a mm-hmm. champignon mën na virus mën parasites nekk parasite comme mën na nekk bactérie mm-hmm. euh, impact bi santé c'est que yenn feebar agent euh, infectieux ne mën na banga am maladie tel par rapport à cela ñu fajj la ci nga wër mhm. mais amna mais feebar yo xamné ne ne que dañ lay traiter c'est-à-dire que c'est à vie amna na yo xamné comme le VIH waaw comme le VIH malheureusement amna na yo xamné xam que do ci guérir à jamais té lolu li koy causer moy ay agents infectieux yo xamné ne ne que day nekk ci yaram mais duñ len mën nañ ko baña sentir wala boko sentiré mu nekk trop tard wala dina nekk sa yaram di développer d'une manière yoo xamné ne ne que yow tu te dis que tu es en bonne santé alors que nekkoo euh, en bonne santé. Alors, les agents euh, contagieux sont-ils à chaque fois quand même la cause de nos maladies euh, Malheureusement, nous sommes à chaque fois li nga de ne nekk cause mhm. des fois nous na nekk ñun sax ñun d'homme à homme par rapport à suñu environnement suñu ñàkk set par rapport à lépp loo xam hygiène parce que tant yi nous seetlu woon ñi ngi wax feebar yu bëri dellu si waat na Afrique à savoir Ebola à savoir euh, rougeole. Euh, yenn feebar yoo xam ne ne que en Europe disparaître na fa fii li nga xam ne ne que mooy Afrique mi ngi fii développé di ñëw di dem euh, par rapport à cela liñ koy euh, seetluwee mooy ne que nit yi ci boppam dafa am lu bëri lu ñu manqué maanaam duñu vacciné wu wala duñu ñu jël seeni antibiotiques seen traitement wala duñ dem def bilan wala ñun suñu bopp par rapport ak suñu environnement ndox yu taa yi day favoriser yenn li nga xam ne ne que mooy parasites yi wala bactéries yi. donc plusieurs facteurs. waaw plusieurs facteurs. quelle est la solution prévention waaw prévention manam fagaru mo gën faju ben bi benen bi moy que à chaque fois nañuy dem di défi bilan benen bi moy que euh, yenn fièvre yi ñu def de telle sorte que mu juggé fi nga xamné nek moy Sénégal mais ce sera difficile par exemple bu ndox bi tawé rek je pense que yi nga xamné nek moy que anophèle femelle yi dinañ fa développer donc c'est c'est un peu difficile c'est un peu difficile et puis euh, pour finir quoi d'autre waaw di wax ne que fii ci Sénégal ñi ministère de la santé mi ngi def ay action par rapport ak prévention par rapport ak yenn feebar yi mais sénégalais yi nañuy gën a nous nañuy gën a xool li nga xam ne nekk mooy hygiène xool seen comportement par rapport ak seen environnement parce que day am impact ci li nga xam ne nekk mooy suñu wérgu yaram. Merci Bintou, c'était Santé Bien-être, les agents infectieux. On continue à 7h28 minutes avec du Let's Get It Started de BEP Black Eye. Group. Nous sommes ensemble après nous séparer. Effectivement, c'est c'est comme euh, les Destiny's Child. Ah, quand on a entendu qu'elles sont séparées, ça mhm. fait mal au cœur. Oui. avantage Effectivement. C'est la loi du business, voilà, du showbiz. <laughs> C'est la loi du business, du showbiz et aussi de l'individualité. Dédicace à Khalisen sur euh, le Facebook Live de King FM, Mamadou Labid, Ibn Aïcha, euh, Ibrahima Badjan, Falilou Djao, Jibinjai, Olid Rame, Jai, Mam Aïtandoy. Borogo Jara. Ils sont tous connectés. Elam, euh, DJ Wuru, Barry, ils sont tous connectés sur le Facebook euh, King FM euh, Live. Donc là, <laughs> Dauda. Alors, forcément, ils n'ont pas le son. Je ne sais pas si c'est toi qui as déclenché les choses. donc, quand il y a la musique, on diminue le son et quand ça revient, on rappelle que le son est de retour, cher So Alors, je, donc je, refais les dédicaces. Hein. Ils sont tous sur Internet, sur le Facebook Live de King FM. Mais oui, mhm. parce que c'est vrai que les auditeurs nous écoutent, mais aussi les internautes nous écoutent à travers le digital, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Khadisen, Mamadou Lamid Ibn Aïcha Khadisen, Ibrahima Badian, Falilou Djao, Jibin Jai, euh, Olid Lichon Jai, Mam Aitandoy, Borogo Djara, Elam, DJ Wuru, Barry, Cher Tigan So, hein, qui me dit, euh, qui me dit, Fatim Naka, Weekend Lombi. Écoute, on s'est beaucoup reposé. Je me suis reposée. Je suis pas sortie de chez moi parfois. C'est comme ça qu'on fait euh, mhm. pour pouvoir avoir la pêche la semaine parce que cette semaine, ce sera une semaine assez mouvementée. Et la semaine prochaine aussi, dans la mesure où on prépare pour le 24 de ce mois. Hein, le grand événement de Youssoundour, euh, présenté par King FM. King FM présente Youssoundour, justement. Est-ce que tu peux mettre la pub à 7h34 minutes, la pub de King FM qui présente euh, Youssundour avant le début du mois de Ramadan et eh oui, avant le début du mois de Ramadan, Youssoundour fera un grand concert en l'honneur de King FM. Vous êtes tous conviés, vous kiffez King FM, vous aimez Youssoundour, vous aimez Youssoundour et King FM, vous aimez Fatim, Oh, Bintou, Nafissa, tous les animateurs. Ben écoutez, hein, vous aimez aussi DJ Boops qui est le directeur de cette radio. Ben on vous invite tous vraiment le 24 de ce mois euh, au King Fat Palace. C'est parti pour la pub et puis on revient. Un événement King FM, vous l'aurez compris, tout est clair. King Fat Palace, King FM, King of the Queens. <laughs> Queen Fatim, uh-huh. Queen Nafissa ça, mm King Bintou. Mm-hmm. Il faut que nous King Fat Palace. Oui, et les autres kings euh, de la radio, c'est-à-dire. Coco Jean. Ouais, non non. comme que ñun <laughs> Pape Cher Diallo. <laughs> derrière nous DJ Voops. dernière. <laughs> ok d'accord euh, tous les mecs seront derrière nous parce que c'est vrai que le matin on ouvre cette radio à travers la matinale de Morning King. Est-ce qu'on peut avoir justement le Sénégal rec de Youssou Nour avant de passer à la rubrique découverte aujourd'hui mon sang est très très chaud. Exactement. <laughs> ah oui, hein mhm. ah bah quand tu restes tout un week-end chez toi, tu regardes que la télé et que tu manges, ah eh ben ça te donne une superbe pêche. Ah, c'est superbe. Uh-huh. <laughs> c'est parti pour le Sénégal Rec de Youssoudour à 7h37 minutes. Ouh, il y a euh, le Facebook de King FM Live qui est en train de, de, peu de petits. Hein. Et tu sais que <laughs> uh-huh. vendredi. Ah bon? <laughs> Mon Dieu. Euh, eh, Mané, eh. on a beaucoup de directeurs, hein, des Lena Gassama, uh -huh. des Djibi, Chapti Janle, ñep ñep ñep ñep hein. Né nañu Bintou, da ngeen ñu wara fay vendredi bi bah, Les auditeurs et les internautes sont aussi durs que moi alors. Ah oui. <laughs> aussi intransigeants, aussi rigoureux que moi. Mané len dem leen ngeen wax ko Fatim bu len ma wax man bintou. Bintu. Mm-hmm. ñu ne ma ok on va voir ça avec Fatou mané Fatim mané len leen mais tes collaborateurs yu discuter <laughs> c'est quoi ça on est où là. on est où là <laughs> bon s'il n'y a pas le Sénégal que je sais qu'on a tellement de dossiers du Youssou euh, d'habitude je suis pas trop en le matin mais je sais pas pourquoi aujourd'hui je pense que j'ai dû prendre un petit café euh, au lion. Hein <laughs> Ça n'existe pas, mais je l'ai créé. De Youssoundour qui balbeur là. Hein C'est parti. La découverte est le parc national des oiseaux de Djouj, qui est situé à une soixantaine de kilomètres au nord de Saint-Louis, du Sénégal. Paradis des oiseaux migrateurs, le parc est le troisième réserve ornithologique du monde. Pour dire que il a été créé en 1971, agrandi en 1975. Le parc a été classé en 1980 zone humide d'importance internationale par la Convention de Ramsar, puis inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Le Djoudj est un site exceptionnel qui s'étend sur 16 hectares dans le delta du Sénégal. Cette cuvette est l'une des rares contrées vertes du Sahel, pour dire qu'il y a une diversité des espèces. Le nombre d'oiseaux migrateurs et estimé à quelques 3 millions, répartis en 350 espèces en particulier, le flamand rose, le pélican blanc et quatre autres espèces d'aigrettes, l'oie de Gambie et le héron cendré. Les canards sont nombreux, à savoir les chouettes, les pilettes et les sarcelles. On peut aussi observer de grands cormorans, des marins pêcheurs ou des balbouzardes. Varans et pitons se dissimulent parfois dans les herbes ainsi que de petits crocodiles. Et en ce qui concerne les mammifères, il s'agit surtout de vaches de change rouge, pata et de facochères. Mais hyènes, cervelles et gazelles dorsa vivent aussi dans le parc. Faut noter qu'il y a aussi des problèmes à gauche, la sécheresse de septembre 1979 et à droite, les inondations de novembre 1999. Depuis la mise en service du barrage de Diamant sur le fleuve Sénégal en 1988, les experts ont constaté une baisse du niveau de l'eau, une désalinisation et un ensemblement fleuve. Ces modifications constituent une menace pour la faune et pour la flore. On a vu en particulier Profilere, Tipa et Framine. Si contre à gauche les photos satellites de la Sana prises en 1979 et 1999, soit avant et après l'aménagement du barrage, mettre en évidence son impact significatif sur l'écosystème de la région. Pour finir, en 2006, bien aucun cas de grippe aviaire n'était signalé au Sénégal. La disposition spécifique de surveillance a été mise en place. Le parc est ouvert de début novembre à fin avril. La visite s'effectue généralement au pirogue. La visite s'effectue en pirogue le parc de Djouc'h. Waouh, effectivement Mon parc boo situé euh, dans la région de Saint-Louis Mon ngi de ci hectares Qui nga xam que dañu euh, passionné de d'animal oiseaux les wala singe yi wala xeet yooyu yëpp boo fa Ok, d'accord. Mhm. Et quoi d'autre par rapport à ce parc qui m'a l'air super joli Parce que les images, quand je vois les images mhm. sur Internet, c'est magnifique. Surtout l'envol des oiseaux blancs. Waouh Parce que Bogi, c'est 3 millions d'oiseaux. Yo, xamné que ñu fay nek mhm. dañuy Europe parce que fofu day par rapport à cela, ñom dañuy fait fi nga parc de Djouj pour ses reproductions mais aussi pour éviter le froid bi fi nga xamné nek moy Europe. c'est très magnifique parce que 3000 oiseaux buñ fa à ah. chaque fois ñu ni répertorié pour plus de 300 espèces différentes. Mhm. C'est magnifique. C'est vrai que c'est vraiment magnifique. C'est clair, on va pas chasser là-bas. Non. Nous <laughs> nga que ne nekk agents agent et forêt carrément parce que espèce là-bas, xam ne nekk dañ ko bëgg protéger parce que c'est en voie de disparition mhm. le fait que nous nous Europe bay ñëw fi nga parc bi ñu ci dinañ périr fii tamit reproduction ou wala seen développement et tout ça par rapport au euh, changement euh, climatique bi à mm-hmm. changement li nga que environnement bi dinañ ci perte yu donc je pense que euh, day gën mettre metti encore ñuy permettre li nga xam ne ne chasse aux oiseaux la chasse aux oiseaux interdite au parc de Djoudj mm-hmm. alors traverser en pirogue c'est ça traverser en pirogue et c'est combien ça coûte combien parce que je suis jamais allée au parc de Djouch pour les personnes qui sont jamais allées waaw pour les personnes qui sont jamais allées dans les conseils ni ñu ba parce que ça dépend vous faites que vous da ngay bëgg réserver eh, hébergement wala ça dépend du nombre de jours yi nga fa bëgg d'accord donc on a la possibilité de dormir. Mm-hmm. D'accord. À côté, amna ay hébergement yo xam ne oh, pour ñi nga xam ne ils veulent faire deux à trois wala plus de quatre jours. Mm-hmm. parce que dañ koy organiser pour jël ben pirogue pour ben nit wala ñaari nit. da fay pertement les doon pour ñoom. c'est une organisation. voilà ils préfèrent avoir ben groupe bo xam ne c'est un nombre bo xam ne c'est colossal. Mhm. Nous, sommes par rapport à cela nous jël pirogue bi ñu def li nga xamné nek moy visite bi. forcément il y a des guides. waaw forcément il y a des guides parce que nous, ñolay mëna expliquer fan lañuy défé sen reproduction fan la ñuy pour nopaleku wala fan la ñi nga xamné nek moy crocodile yi nekk parties wu ah, animal bu nekk des crocodiles waaw amna côté bo xamné nek amna fa légui <laughs> par doto <laughs> dootoo si si si moi je suis une curieuse euh, si <laughs> euh, mm. par rapport à cela fu ci nekk rek amna site bo xamné nek di nga ànd ak guide bu lay wan nekk fi faut faire attention fi mm-hmm. faut se comporter comme ça parce que c'est des ay oiseaux la yoo xam dañuy bëgg tranquillité dañuy bëgg benn sérénité donc am moment ne faut pas les déranger. faut pas parler voilà silence complet. complet mhm. nga ñëw admirer que bu digital bi couleurs noir rouge ils sont très vraiment magnifiques. d'accord mhm. de de beaux oiseaux. pas de chasse, des crocodiles et il y, y a, des singes, tu m'as dit aussi. Voilà, il y a des singes, il y a une espèce de Par exemple. Euh, bon, Ok, rapidement. <laughs> des singes, des oiseaux, plus de 300 espèces, des crocodiles aussi. Des vaches. Des singes rouges, mom ay pata. Amna mhm. ay facochère, amna ay Ah, mhm. d'accord, ok. Amna ay chats de Libye. Des chats de Libye. Wow. Bien, bien. J'ai une une rubrique découverte. Découverte, voilà. chats de Libye. Amna ay serval at ay gazelle. Gazelle dorsa. Gazelle, d'accord, ok. Donc euh, c'est une réserve, euh, on mhm. dira un parc, euh, une réserve très bien organisée mhm. avec beaucoup d'animaux et si vous voulez passer vraiment 2, 3, 4 jours de sérénitude, mhm. donc on vous propose le parc de Jude qui est vers la région de Saint-Louis, c'est ça. Merci beaucoup Bintou pour cette découverte. Alors qu'est-ce que les internautes disent Ils disent que Jibinda et les oiseaux migrants font la beauté du parc. Eh oui, il a totalement raison. Djibinjay est-ce que tu es déjà allé, euh, euh, au parc de Djout Sincèrement, il faut y aller. Ben, moi, il faut que j'y aille personnellement parce que c'est quelque chose à découvrir. En plus, c'est du tourisme interne. C'est du tourisme interne. Euh, pour noter que Ben Point avec Len Sonol Fofu, mhm. en 1979 à 1999, a amone ñaari phénomène. 1979 mhm. dafa amone sécheresse. 1999 mo amone inondation par rapport rapport à cela ndox bi dafa wàcc de bu baax a baax mhm. ba pare salinité bi dafa dafa wàññeeku bu baax a baax loolu mooy problème parce que ñi nga xam ne nekk mooy oiseaux ils ont besoin de cela bu ndox bi wàccee rek day défavoriser li nga xam ne nekk mooy seen ñëw et même leur reproduction voilà leur reproduction mm, mm. mais par rapport à cela ñi nga xam ne nekk mooy ministère bi ak agent des eaux et forêts ñi ngi def le maximum pour que ñi nga xam ne nekk mooy oiseaux yi di mën a dellu si à chaque fois d'accord 7h50 minutes euh, dédicace à Bibette Cham sur le Facebook euh, King FM. Radisson, Makamara, Gamou, Barça, Samb, Licho, Njai. Euh, et puis Cher Tidiane qui dit que voilà pourquoi on n'était pas là vendredi matin par rapport à la matinale. Mais c'est parce que les filles ont fini à 4 heures du matin. Imaginez le jeudi. Elles ont fait la couverture vraiment du mémorial de Bob Marley. Vous finissez à 4 h du matin le jeudi. Vous ne pouvez pas quand même vous réveiller euh, à 5 h du matin pour faire une matinale à 7 h Ça va être compliqué. Donc, du coup, euh, vendredi, c'était off. Euh, je ne pouvais pas faire la matinale toute seule parce que ce serait pas une vraie matinale. Ce serait peut-être une émission musicale, mais pas une matinale. C'est, on continue en musique avec Don Omar. Otra noche, ça va swinguer. Alors, préparez un petit feu vos godasses et filles. Si vous êtes en route, vous pouvez dodeliner de la tête, c'est-à-dire tourner la tête de gauche à droite ñi lay de dinañ ne waa baa kii jàmm la. pourquoi <laughs> ngay def nii ci oto bi. <laughs> King FM 99.4. souvenir, souvenir. cela fait plus de quatre années que j'enseigne et cela fait quatre années que je dispense mes cours dans des abris provisoires. Je n'ai jamais été dans une salle de classe et pourtant, je sais qu'il y a une très grande différence entre les enseignements que l'on dispense dans une salle de classe et ceux que l'on dispense dans de telles conditions que vous nous avez trouvées, du côté des enfants comme du côté de l'enseignant qui dispense les cours, car il y aura un impact sur les explications du maître et éventuellement sur les résultats des élèves. Comme vous le voyez ici à l'intérieur, tu aperçois tout ce qui se passe aux alentours. Donc les enfants ne suivent pas tout le temps. À chaque fois qu'il y a un bruit à côté, ils essaient de jeter un coup d'œil et la fraîcheur qui nous gêne ou nous fatigue. Et les après-midi, c'est le soleil, surtout en cette période de chaleur. Oui, c'est exactement dans de telles conditions que la plupart des enseignants qui sont dans les campagnes font leur cours. Le ministre de l'Éducation avait promis la construction de salles de classe. Il faut dire que aujourd'hui, Aujourd'hui, nos autorités doivent tenir en compte que les bonnes conditions de travail impacteront sur les résultats des apprenants, même si le fameux ex-ministre de l'Éducation avait estimé lors du premier vote du budget de ce ministère que l'existence d'abris provisoires dans certaines localités est un mal nécessaire. Nous lui répondrons ceci. Il ne faut pas chercher à élever le taux de scolarisation du pays, mais aussi il faut miser sur la qualité des enseignants ou des apprenants. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire court pourquoi parce que notre hutte est tombée. Nous sommes fatigués, le vent et la poussière nous fatiguent et il faut bien suivre le maître avec ces conditions. C'est impossible. Ce n'est pas prudent d'être sous une hutte car elle peut tomber sur nous. C'est vrai que nous voulons enseigner, mais dans ces conditions, ce n'est quasiment impossible. Pour dire qu'aujourd'hui, les abris provisoires existaient que dans les écoles primaires. Aujourd'hui, nous les retrouvons dans les collèges et les lycées. Pareillement aussi pour l'université Charles Anta de Dakar, nous avons des cours qui sont dispensés dans certaines écoles primaires environnantes. Au 21e siècle, à quand la fin des abris provisoires dans les écoles au Sénégal 8h03 minutes, euh, les abris provisoires ou bien nos abris provisoires. Alors, euh, explique-moi tout ça. waaw euh, tay dama delluwaat souvenir souvenir pour ñi nga xam nous avons dañoo abris provisoires. Les abris provisoires. abri provisoire mooy genre classe de paille en paille lañ koy défaré d'accord yenn élèves ci lañuy jàngé wala yenn étudiants yi sax si la ñuy ci université Cheikh Anta Diop. ça dépend ci milieu bi nga nek par exemple ay Médina yoru Fula fa nga xamné moko moy ko hmm. wala yenn région yu bari amuñu ay salle de classe. Hmm. par rapport à cela dañ koy remplacer at ay euh, li nga xamné ne que moom la ñuy defaree néegu ñax. Hmm. moom at ay salle de classe. té fi ci Sénégal autorité yu bari wala beaucoup de gens yo xamné ne que ñu ngi jóge ci région bi. dañoo jàngé ci li nga xamné que abris abri provisoire. D'accord, et c'est dû à quoi ces abris provisoires euh, Ministère euh, de l'Éducation peut-être budget doyul. à mhm. ay école yu doy. Mhm. léegi dañu ne euh, suñu abri provisoire rek moom la at solution d'urgence pour l'État. d'accord pour élèves yi nga xam ou étudiants yi nga salle de classe yi doyul école yi doyul université doyul ñu pour que ñu mëna jang dañ leen ni tabaxal ay abri provisoire mom nañuy wone ni ci li nga xam nek moy site bi mm-hmm. dañ ci def ay table mais niñ koy wëralee euh, du ciment du lepp lo xam nek c'est dur c'est du fer lepp ay paille lañ koy tabaxé pour permettre étudiants yi wala élèves yi ñu mëna suivre sen cours yi université Cheikh Anta Diop par exemple ñom du ay paille lañuy utiliser mais bâche yi bâche yi ñuy pour mariage wala pour cérémonie mom nañuy utiliser comme abri provisoire avant ou ça existe toujours ba légui mi ngi exister mais pour souvenir souvenir ñi nga xamné nous que jóge nañ ci région yi wala ñi ngi fi jaar nañ université mais jaar ci yi nga xamné ne que ay abri provisoire pour te dire qu'il y en a tellement plus de 6000 abri abri provisoire le ci Sénégal. d'accord dans les villages. waaw même euh, Ziguinchor ñom ñi ngi tollu ci 567 abris provisoires. Tambacounda ñi ngi ci 441. Mhm. Louga ñi ngi ci 141 637. mi ngi ci 137 Thiès bi nga que a ville de Dakar mi ngi ci 530 abris provisoires. donc il faut que le gouvernement se lève pour pouvoir quand même construire euh, des écoles euh, au lieu des abris provisoires parce que ça fait un petit peu mal hein, de voir que on sent que les professeurs sont là, on sent que les élèves sont là parce que sur le digital, euh, voilà, on, montre les abris provisoires, mais ça fait quand même mal. Quand il pleut, comment mhm. ils font Dañuy arrêté cours yi, su ngelaw bi bëree dañuy arrêté cours yi ben euh une moment d'inattention bu amé rek aux alentours mhm. ñi nga xamné que moy élèves yi dañuy arrêté parce que du am capacité comme euh, concentration pour élever que élève nañ dañuy nekk mais à chaque fois ñu ngi suivre li nga xamné que moy à côté mhm mais abri provisoire dañu ne au début que dañuy def solution bo xamné ne que c'est momentané mhm. mais dañu gis ne que ba légui mi ngi continuer dem na ba université Cheikh Anta Diop ça veut dire que abri provisoire dañ ko utiliser légui comme ay salle de classe yo xamné ne que c'est normal alors que c'est pas normal parce que ñi nga xamné ne que dañuy jang bien que euh, dañuy bëgg wàññi nombre d'élèves ci classe yi mais bo leen dindé ci biir classe yi nga duggal leen ci biir abri provisoire je pense que taux de réussite wala taux niveau intellectuel bi wàññeekoo rek li amna ci impact manam abri provisoire donc les solutions quand même parce que là c'est c'est un petit peu dramatique. malheureusement nak ñi nga xamné ne ne que ci région yi diko dundu carrément xamnañ situation bi que ni la fa ça fait des années et des années ça fait plus de 4 ans 5 ans 6 ans solution est que euh, peut-être un budget du ministère de l'éducation nous avons des écoles, ay école tabax ay provisoire mais si nous avons ba fi nga xam que l'Université université Cheikh Anta mhm. conditions de travail nous avons yoo xam ne provisoire lañ ko def je pense bien que ça sera un peu dina xaw des à remédier une solution pour euh, dindi li nga xam ne abri provisoire alors il y a Lito qui dit mais il faut quand même reconnaître que des efforts euh, importants sont en train de se faire. waaw c'est vrai qu'il y a des efforts yoo xam ne nekk état bi mi def mais boo jëlee li nga xam ne région yi yëpp bu ci nekk Thiès mii ñu gën a rek am 530 abris provisoires ça veut dire que cas bi critique na. C'est toujours critique. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des efforts, mhm. mais ça reste toujours critique. Peut-être qu'il faut élève dafa soxla mhm. taux d'apprentissage mhm. c'est-à-dire que boo waree jàng 8 heures ci journée bi mhm. nga jàng ci 5 heures c'est compliqué parce que si village yi pour te dire que élève day jàng sax pas bu ko soxlawee bu ko ñëwee woo day génn mu dem ko Manuel Fonso, à l'université Gaston Berger, on a des amphithéâtres préfabriqués, euh, université provisoire Point d'interrogation. C'est une question qu'il pose. Est-ce qu'il il dit qu'à l'université Gaston Berger, ils ont des amphithéâtres préfabriqués donc, est-ce que ce sont des universités provisoires euh, selon toi Par rapport à l'université Cheikh euh, université Gaston Berger, j'ai pas trop d'informations. Mhm. Mais l'Université Cheikh Anta déplacer au Didem, mhm. c'est sûr qu'il y a des abris provisoires. Je ne remplacer par mhm. Je sais pas université Gaston Berger s'ils ont le même système ou pas, mais on va vérifier après nous ñëwaat indi information bu claire. et pour Lucas, c'était juste une solution intermédiaire entre temps que des en, attendant que les amphithéâtres soient construits construit. Mm-hmm. C'est vrai que l'on l'a mais depuis 4 ans, 4 ans,

abris à, abri provisoire de que solution. En tout cas, ma camarade, dit ce n'est pas normal, ça. Le gouvernement doit agir. Litonia est toujours qui revient. Il faut accélérer la construction des salles de classe. Il faut bâtir les salles de classe. Justement, par rapport à l'université cher Diop euh, dont tu parles, euh, est-ce que euh, c'est peut-être les gens qui font droit, puisqu'ils sont nombreux, c'est eux peut-être qui, qui, ont des abris provisoires, ou bien c'est toutes les non. facultés université Cheikh Anta Diop dafa am faculté yo xam ne dañ ko nek di ko tabaxaat. di ko mhm. rénover mhm. par rapport à cela légui yenn étudiants ils sont obligés ñuy tourner di rouler do fixe amo classe bo xam ne c'est fixe wala univers euh, département bo xam ne c'est fixe. Mhm. amna ño ñoo xam ne dañuy def roulement donc amna ño ñoo xam ne dañuy étudier ci li nga xam ne moy mooy abri provisoire que ce soit fac médecine fac droit wala yenen faculté yi selon nous, nga avons ne que organiser université disponibilité des classes à disponibilité des abris provisoires les étudiants yi dañuy obligé di jangé ci abris provisoires Djibinjay, euh, c'est pas facile de construire ces amphithéâtres car ça demande d'énormes budgets avec l'augmentation des étudiants. Oui, augmentation des étudiants, augmentation des élèves, augmentation du euh, taux de scolarisation bi dañuy vu que université bu et instant bi mi ngi donc ils sont obligés ñu jël li nga xam abri provisoire pour les étudiants parce que c'est une solution d'urgence mais ça continue et ça a tendance di répéter à chaque fois. Mm-hmm. parce que boo demee université Cheikh Anta Diop nga fekk étudiants yi nga xam ne ci euh, abri provisoire c'est des conditions qui sont déplorables. c'est déplorable parce que day temps un deux nga jël bâche nga dugal ci ay nit presque 40, 50 euh, personnes ëpp na 100 personnes ni di toog ci suuf ñi di toog ci kaw c'est des conditions yoo xam ne ne que c'est pas favorable nga boole seeg ñoom seen problème personnel environnement beeg social bi des fois am ñoo xam ne du ñu et tout ça c'est pas évident que ngay jàngee ci ay abri provisoire bi qui dit ça c'est un fléau à éradiquer euh, je pense que comme on dit en wolof so amul yaay na c'est ça donc c'est un mal nécessaire un petit peu en attendant qu'on construise euh, des amphithéâtres Oui, boo gisee yenn suñu yenn ministres wala yenn autorités mhm. amphithéâtre c'est des autorités ça veut dire que les ci ay abri provisoire ça veut dire que yàgg mhm. je pense que il faudrait que ñu jug ci légui c'est vrai que tabac, dafa cher mais euh, tabax ben classe pour ben sm 2 par exemple ngane yenen ni dang koy défé ay hutte mieux vaut que nous, tabax ben yoon wala ñu xol élèves yi naka lañ koy organiser pour te dire que ñi une université virtuelle ñu ngi ci première année ba légui Khadisen, selon moi on doit construire d'autres universités. Wow, nous ngi ci mais ça prend du temps parce que tabax université tabax ay amphi ak lii nga xam ne que filière bi ñu am c'est compliqué peut-être que c'est des solutions yoo nous ne que dañ ko mettre en place mais mettre guñ en œuvre mhm. ci lañ mais je pense bien que à chaque fois il faudrait que nous accélérer suñu procédure parce que ñi nga xamné ne que moy étudiants et wala élèves ils ont besoin d'être dans des conditions yo xamné ne que c'est favorable Djibinja qui revient encore et les nouveaux bacheliers aussi ne veulent être orientés qu'à Dakar alors qu'il y a d'autres universités. Waouh, il y a l'université de Bombay, l'université Gaston Berger, mais il faut savoir que orientation ça dépend euh, noti Parce... Donc, ce qui veut dire que si on t'oriente sur Dakar, c'est parce que tu es un élève excellent. On peut dire ça Est-ce qu'on euh, peut dire ça Par exemple, si on l'a orienté Université Gaston Berger, ça veut dire que tu as des très bonne note nga mhm. Université Dakar, dañ la fi orienté selon ta filière bi nga tamu wala selon tamit euh, activité bi Donc dans les autres universités, il n'y a pas toutes les filières. Amna, amna yo xamné nek amna fi Dakar, mhm. mais amul Université Gaston Berger amna bo boo nek amna bambay mais amul fi parce que waaw. je savais pas. waaw parce que amna filière yo xam nek ne que mënoo ko defee fii Dakar forcément il faut nga dem ba université Gaston Berger lundi prochain dinañ ci wax ci façon filière yi nga que ça existe at ban université moko am ban université moko amul c'est vrai que dañu université condition fa motax ñu d'accord parce que université fi mu da fay sori amna mhm. ñu la ñu duñu bëgg a yu ñu mhm. parce que Dakar Dakar la facilité bo xamné que di connecté wu di tes parents qui sont là alors que ñu bari, suñ démé université duñu am bobu duñu mëna am yoyu possibilité. Mhm. université Saint-Louis tamit amna ño xamné nek duñ fa am ay mbokk ñu ci bëri seen mbokk ñu ngi Dakar kon dañuy préférer ñew université Dakar mais tamit découvrir daale Dakar ba paré né Dakar mooy seen. Euh, Eldorado comme ñi nga xamné ne que dañuy dem hein. voilà mhm. ñu bari motax ñuy préférer di ñew fi nga xamné ne que université Dakar. Bon, très instructif tout ça, en tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup Bintou, 8h15 minutes, les internautes réagissent vraiment à toutes les rubriques, c'est très très très bien. Merci beaucoup euh, les internautes. Radicen, j'ai une fois visité Ulucad, mais dommage, je voulais je voyais des gens euh, assis par terre, euh, voilà, sur les murs, etc., euh, etc. il y a aussi l'université virtuelle. après, ça dépend de ce que la personne veut, l'étudiant veut. Hein. Université virtuelle, voilà, il étudiants yi ñuy orienté ci université yi nga que mooy privé parce qu'il y a à peine de ans si je me trompe pas état bi dafa am système bu bees mooy que étudiants yi nga xam ne orienté wuñ ci université mhm. soit ñu yóbbu leen université virtuelle wala dafa am partenariat avec école privée yi mhm. ñu yóbbu leen privée euh, école de formation. école de formation privée. Mhm. les état bi moo lay prendre en charge ba nga def bac plus 3. so defé bac plus 3 les meilleurs ñu jël len pour master état bi la master 1 et sa master 2. c'est des systèmes c'est des solutions yo xamné état bi def pour désengorger li nga université mais malheureusement du ne lañu pas orienter du ñëpp lañu mëna inscrire tamit. effectivement que des fois muy am ay déséquilibre wara a ngay gis yenn nit yi ñu yobul len université virtuelle comme li ma la ko et rek ñi am bac 2012 mille nous euh, mhm. première année université virtuelle pour te dire que. c'est pas possible. ouais pour te dire pour te dire que. et comment ça se fait. système université virtuelle bi personne ne comprend ba pareil, il faudrait que nga une machine il faudrait que ait connecté ou et tout ça Il y a beaucoup de problèmes yo xam nek mi ngi ci ñu ci université virtuelle mais ñu ngi perte temps. Oula euh, Manuel Fonso, qui est de justement l'université Gaston Berger, l'État privilégie l'orientation en masse sans se soucier de la qualité de l'enseignement. Djibindiaï, Lito, d'accord, il dit <laughs> la ruée pour les places assises et parfois même des bagarres à l'université. Euh, excellent star, First qui dit pourquoi pas construire d'autres centres de formation cause à cause des bacheliers qui veulent toujours aller à l'université alors qu'ils n'ont même pas le niveau de dem pour faire, faut que rek non nous dem université après, euh, la plupart, euh, vous savez, ils n'ont pas trop euh, les moyens, les parents n'ont pas trop les moyens, ils sont battus jusqu'à arriver à un niveau universitaire, les moyens ne suivent pas derrière, donc ce n'est pas évident, c'est, une, c'est, un, cas très très compliqué l'éducation ici, c'est pourquoi même chaque année il y a des grèves, mhm. chaque année le ministre de l'Éducation, il a des problèmes avec les étudiants. Donc il y a même un jour, j'ai dit à, au Big Boss je lui ai dit, ça, ça vous dirait pas d'être ministre de l'Éducation puisque vous êtes une référence <laughs> au Sénégal et puis que les étudiants vous aiment bien. Peut-être que vous allez trouver eh, des, des, solutions et tout ça là. Euh, donc il me regarde, il me dit Fatim, laisse-moi tranquille. Ah <laughs> Pour te dire que ça manque pas. Mhm. Université de formation, il y en a tellement fait. Mhm. Mais malheureusement, il y a une école, n'est pas accréditée par l'État. Oui. Il y a une école, est accréditée par l'État, mais ça coûte excessivement cher. Mm -hmm. Ngolemi wala nga jóge Medina Yoro Fula mhm. bo ñëwé fi c'est des conditions yo xam ne que c'est extrême bo gissé c'est des réalités pour que nga jënd mburu 150 cinquante université am na ñoo que amuñu ko donc je me dis que c'est difficile mhm. que ngay dem di inscrire si ay école de formation paraît-il que quand tu sors de l'université que ce soit Gaston Berger ou bien l'université de Dakar ou bien les universités à Bombay euh, au Sénégal mhm. tu tu tu ressors grandi parce que tu t'es forgé de toi-même avec des difficultés, euh, avec des problèmes assez drastiques. Ouais, normalement, parce que nous savons que quand que côtoyé naa leen nee des fois dañ doon naan ndox sax di reetaan dem le fait que ne nous nañ pas tëdd. Mhm. pour te dire que si fa jugee par rapport au nombre de personnes yi fay une humour condition de jàng jàng fa je pense bien que war am compte euh, ben comportement wala mentalité que ça doit te changer parce que université comme niñ école ça t'apprend beaucoup de choses est toujours. Il y a la politique de la formation professionnelle avec la construction des ISEP. Il faut une sensibilisation pour que les jeunes les fréquentent. Euh, merci beaucoup les internautes et j'espère que les auditeurs aussi sont en train, euh, voilà, d'apprécier. Souvenir, souvenir, euh, nos abris provisoires. Il est 8h19 minutes. On continue en musique avec Peace square titre Danger. DJ Mighty Mike. that next. finir la saison et de ramener ce trophée en guise d'hommage à son paternel. Effectivement, euh, il avait posté euh, voilà la photo de son père euh, avec lui à l'hôpital. Son père était malade, donc le père de Paul Pogba est mhm. décédé bientôt. Pogba, moi je à mhm. chaque fois. Voilà. Ok. Et qui est d'origine guinéenne. Oui. Il joue oui. Le monde adopté. Non, non, non, non, non. Toi, tu parles de euh, Mario Balotelli, qui est d'origine ghanéenne. Ok. D'accord. C'est vrai que ça m'a si C'est vrai. Toi, tu es, plutôt basket. Wow. Ok. On continue toujours. Euh, le People Jay-Z signe un contrat record pour une tournée jusqu'en 2027. jay <laughs> Comment tu l'appelles jay <laughs> Elle est excellente, celle-là, NJZ. Ah, bon, hein En tout cas, le rappeur sera en tournée jusqu'en 2027. Il a signé un accord avec Live. 2027, ma grande. Ah, Et ah. eh oui, il a signé un accord avec Live Nation de 200 millions de dollars. Ah, pour des dates pendant 10 ans et à 47 ans. Il n'est donc pas prêt de prendre sa retraite pour le moment. De quoi mettre à l'abri sa petite famille et puis sa femme Beyoncé, leur fille euh, Blue et les jumeaux qu'ils attendent. Faut le faire quand même. Hein. Signer un contrat record pour une tournée jusqu'en 2027. Là, actuellement, on est en 2017. 2027, 10 ans. Yo! Really? Ah. Eh, excellent. Ah, très, Excellent, il a bien géré son histoire. Euh, comment tu l'appelles encore Jay-Z. <laughs> C'est clair. Euh, alors, on continue avec euh, qui d'autre comme People <laughs> Plutôt, plutôt de l'insolite. Insolite. Alors là, alors là. C'est insolité. Uh -huh. <laughs> Depuis tennisman, En tout cas, un homme saute dans une fosse au lion. Le gars, il est taïwanais. Un homme ivre a sauté dans une fosse au lion, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, bah, il s'en est sorti indemne. C'est normal. Non, mais il était ivre. Waouh, c'est <laughs> normal. il a pensé que quoi Que les lions, euh, c'était des quoi lions yi dañ lu xet bi rek ne dañ ci duñ ko il nous dérange avec cette odeur c'est quoi ça non mais les lions l'ont même pas touché duñ ko laal xet bi dañuy ne kii instant odeur bi mu andal daf mhm. pour ñom on bëgguñu lu baax lu baax lu frais. Mhm. lu ah non mais quand même. encore de l'insolite euh, ça se passe en Italie c'est la marque Tempo qui a lancé cette idée de test de grossesse destiné aux hommes messieurs eh oui c'est une idée euh, il paraît originale qu'a imaginé la marque italienne Tempo afin de les impliquer dans la révélation de la grossesse ils ont imaginé un concept unique un test de grossesse réalisé par la femme reliée à une application qui donne le résultat en direct sur le téléphone de l'homme. Ah, pourquoi pourquoi imaginable ñom seen xel xalaatu ko sax te mhm. pourtant mën na nekk ah, man je trouve que c'est une bonne idée am na film boo xam ne que ku góor ki moo nekkoon en état par rapport ak ku jigéen ki oui c'est vrai xam nga ci la doog a respecter ku jigéen ki dana lii yëpp ngay dund donc ça veut dire que ça ne badine pas d'avoir un bébé dans dans notre ventre. Ça, c'est clair. Voilà. Il y en a euh, même euh, qui ont testé euh, d'une manière scientifique. Alors, ils se sont couchés, ils ont dit à un scientifique, vous mettez l'équivalent des contractions mhm. sur moi mhm. et je vais sentir ce que la femme ressent quand elle a des contractions. Alors là, l'homme, il n'en pouvait plus. Arrêtez, j'en mhm. peux plus. Et c'est là qu'il a dit à sa femme, respect. respect. Ouais effectivement, respect. On continue toujours euh, dans le People, le classement des 5 plus grosses fortunes du rap US. Eh oui, comme chaque année, le magazine Forbes a fait le classement des 5 plus grosses fortunes du rap US euh, aux États-Unis. Euh, et c'est P. Diddy qui règne en maître sur le rap game avec 820 millions de dollars. Cet entrepreneur de talent a su investir intelligemment avec sa marque de vodka, Cyrock et la griffe de vêtements Sean Combs qui cartonne à travers le monde. Jay-Z le suit de très près avec un, un, de, de 810 millions de dollars grâce à l'investissement de 200 millions pour euh, Tidal apporté par Sprint en janvier dernier. Dr. Dre est troisième avec 740 millions. Le producteur jouit de la force d'Apple sur sa célèbre marque d'enceinte Beats by Dre, qui mhm. est extrêmement populaire dans le monde entier. Birdman hérite de la quatrième position avec 110 millions de dollars et il est suivi de très près par Drake, ton Drake Bintou, qui est à 90 millions suite sa réussite musicale. Oui, c'est vrai que de Dr. Drake, par rapport à Mark Bittenby, ça mhm. marche très fort. Mais par contre, mhm. Mhm. P Diddy ou Jay-Z, ça, ça m'étonne. Ben, parce qu'il a su investir. C'est une question d'investissement, ma belle. Si tu investis, ça te rapporte plus. Mais Nia Z, investir. Mais arrête-moi avec Ndiaye Z. <laughs> <laughs> ça me tue. jay oui, il investit, mais peut-être que l'investissement de P. Didi est plus conséquent et plus colossal. Et voilà, il faut avoir aussi le nez de l'homme d'affaires quand tu sens que si j'investis là, ça va me rapporter tant. Mhm. C'est des calculs, c'est des stratégies. Hein. Euh, puis Didi Mom, il y a une émission qui a été genre 10 à 15 personnes. Qui ont fait des tests qui ont fait des tests. La personne qui a fait que le choisir, mhm. moi, nit à côté de lui nek conseiller mhm. mais il ne badine pas parce ah. que dans les di ci cérémonie fépp pour voir ne activité am la rek dañ concurrence les donne day doon tamit stratégie ak mhm. technique légui au fur que émission bi di dem série yi di dem mhm. day éliminer à chaque fois parce que nan toi Bintou t'as pas la compétence par rapport à ça par rapport à ça je te remercie légui ki nga xamné que mom lay choisir à la fin qui da représente des des marque PDD donc je pense que euh, par rapport à l'investissement, investissement. Ah le choix des personnes qui font faut le faire intelligemment. faut être rigoureux. Mhm. faut être stratégique. faut être organisé. Ah Tout ça, eh oui, pour avoir de l'argent, parce que ce n'est pas évident. Mhm. Aux États-Unis, tu peux te réveiller euh, milliardaire, millionnaire et te coucher pauvre. Pauvre, Ça va vite. Mhm. Comme -hmm. oui. Comme George des moments c'est un ben euh, extrait, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes face à cela yenn y yi da leen di jël di leen jaay et tout ça pour ah fay des pour hmm. te dire que mën nga am xaalis léegi léegi comme mën nga pauvre léegi léegi. c'est clair time is money. Eh oui c'est un niveau de vie tamit. dañuy bëgg di jënd ay yëre cher. di mhm. dugg ci ay des yu cher. di jënd ay haute waaw. surtout les blacks. Ah surtout les blacks on est très dans l'apparence nous les blacks. Hein. Ah que ce soit aux États-Unis en Afrique. Mhm. on aime bien le bling bling on aime bien aussi gaspiller montrer que you know. yachts tout ça mhm. gisoo rek euh, Beyoncé at euh, Jay-Z <laughs> mhm. seen euh, jumeaux yi waaj a ñëw ñu ngi ciy dépenser énormément d'argent par rapport ak seen décoration et tout ça guñu sax ñom ñoo gëna tekki ñu bari fi ci Sénégal <laughs> c'est grave c'est vrai juddaguñu ñoo gën a tekki ah <laughs> ci biir Sénégal par rapport ak yenn yenn nit yi ah ñu ah bari même <laughs> alors qu'est-ce que les internautes euh, disent euh, euh, sur le Facebook King FM je vais, je vais voir ça rapidement mm. I'm gonna you know 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 alors sur le Facebook de King FM qu'est-ce que les internautes sont en train de nous dire. Ah, euh, qu'est-ce qu'ils disent hein? mais je, je, vois je vois pas le live. Ouais. Je vois pas le live. Ah, il est là. Ok, d'accord. Merci. Maguette Gay, euh, dédicace à toi. Gay RFM. Euh, qui d'autre rapidement le digital Qu'est-ce qu'ils disent Est-ce qu'ils sont en train de parler de ce dont on a parlé par rapport aux people Yes rapidement. Mhm. Non, bon, c'est pas grave. On continue en musique euh, en attendant le portrait du jour, Blaise Diagne. On continue en musique avec Sean Paul, Hold My Hand. Origine sénégalaise. J'aurais préféré mon équipe sénégalais pur, Mais on a dit les artistes. Ouais wa bah, à part moi. mais euh, attends on est numéro un mais qu'est-ce que tu veux il y a Akon Sénégal Black Coffee d'Afrique du Sud qui est numéro 2 Hugues Mazekela d'Afrique du Sud qui est numéro 3 Don Jay-Z du Nigeria celui euh, qui a fait Doro Bucci. wa ni ça me surprend je suis pas surprise par rapport à Wizkid Davido. Mm-hmm. parce que nous, sommes ngi ci showbiz à 100 Nous business mais aussi nous ngi effectivement donc euh, par rapport à leur position. Je je suis pas surprise mais bon Bougonna on a beneen sénégalais nekkaat a liste bi nag de <laughs> mais on est numéro un c'est quelque chose, c'est quelque chose, Bintou. tinache Americano, zimbabwéen numéro 5. Mhm. 6, Jaidena, que tu aimes bien. Oui. Oui, qui est Americano-Nigérian. Whiskey Nigeria, Davido mhm. Nigeria, Sarkozy Ghana et Oliver Stugutski, qui est Zimbabwéen. Bon, disons que les Nigérians ont pris ah, la palme. et Eh ouais, eh <laughs> ouais, eh ouais, par rapport aux artistes les plus friqués d'artistes, euh, d'Afrique, pardon. Les artistes plus faits d'artistes Qu'est-ce qui se passe <laughs> Ok, alors qu'est-ce qu'ils disent euh, les, euh, les internautes euh, par rapport au, à King FM et tout ça Le problème de Daouda. Dédicace à Ablaï Chao, Khadige Ablaï Chao, Suleiman Jara et Khadisen. Bon, ben, portrait du jour. Nafisa n'est pas là, mais son portrait est là, c'est-à-dire Blaise Gagne. Merci. 1, 2, 3, portrait. Lesdian est un homme politique français né le 13 octobre 1872 à Gorée, au Sénégal, et mort le 11 mai 1934 à Cambo-les-Bains, en Pyrénées-Atlantiques. Il est le premier député africain élu à la Chambre des députés françaises. En effet, jusqu'à cette date, les précédents députés noirs au Parlement de la France étaient originaires des colonies françaises des Amériques. Il est également le premier africain sous-secrétaire d'État aux colonies. Fervent assimilationniste, il doit sa renommée à sa volonté de faire participer pleinement les Africains à la politique française aussi bien durant la mise en place des structures coloniales qu'une fois ces dernières installées. Il a également joué un rôle important en faveur des droits africains engagés sur les troupes coloniales. Né d'un père lébou, cuisinier et marin, et d'une mère monjac originaire de Guinée-Bissau, Antonia Prera, Gala Mbaye est très tôt adopté par la famille Crespin, une famille métisse de notables de Gorée et de Saint-Louis qui lui donne le prénom de Blaise. Bien que né avant la conférence de Berlin, en grandissant à Gorée, une des quatre communes qu'il qualifiera plus tard de berceau de la France africaine. Il bénéficie de plein droit de la nationalité française. Ce statut de citoyen lui permettra d'accéder à d'importantes fonctions dans l'administration coloniale une fois celle-ci mise en place. À 8h50 minutes, pro fil, mhm. joli portrait de Blaise Diagne. Ouais. Parce que le 11 mai, c'était Bob Marley. Oui. En même temps, Blaise Diagne. Tout à fait. Mais malheureusement, Bob Marley mon mort King n'a moi, Blaise Diagne. Mhm. mais Nyom c'était leur anniversaire de décès. d'accord alors qu'est-ce que tu penses de Blaise Diagne. Waouh, Blaise Diagne euh, c'était un homme qui, euh, intellectuellement il a prouvé par rapport au colonialisme. Mhm. Euh, par rapport que cursus administration coloniale bi Mm. parce que en 19, de 1892 ba fi nga xamné ne ne que 1919. Mm-hmm. il a eu un parcours bo xamné nek administrativement fu ci nekk laal na fa. effectivement il a eu son empreinte. Ouais. Mm-hmm. ba paré facilité bo xamné nek amna ko par rapport ak ñi nga xamné ne ñoo doon gouverneur yi parce que Blaise Diagne mom lañu yoni won en 1919 fi nga xamné nek moy Guyane. Mm-hmm. pour mu waxtaan ak ki nga xamné nek moy gouverneur bi par rapport ak facilité bi fi ci Sénégal ak fofu ci Guyane. donc ça veut dire que c'était un homme bo xam nek côté politique at côté revendication bu ci nek amoon na wàll boo xam ne mi ngi ko don bay. côté diplomatique Diplo aussi voilà moo tax ñu yoni won ko fa nga xam nek moy que mooy Guyane. Mhm. il avait ben capa ay capacité mais il avait aussi l'esprit at parole côté motivation par rapport ak ñi nga xam ne nekk ñoo doon sénégalais yi doon euh, xeex ak colonial yi bu ci nekk rek am na liggéey boo xam ne nekk mi ngi ci doon def ki ñu doon wax Blaise Diagne. et même il y a une rue. Mm-hmm. rue Blaise Diagne euh, école Blaise Diagne. Mm-hmm. at aéroport Blaise Diagne. voilà. Ah, donc c'est une grande référence, au Sénégal. Donc comme quoi, dans la vie, il faut toujours laisser son empreinte, quoi qu'on fasse. Ah il faut toujours laisser son empreinte parce que ça permet euh, aux gens déjà de te connaître, de savoir ce que tu as eu à faire. Mhm. C'est un vrai patriote. Mhm. Oui. C'est un vrai patriote. Il a lutté pour le Sénégal. Mhm. Il a lutté pour les droits des Sénégalais. Par rapport à cela, mon de euh, pendant 19 ans, de dafa dundu pour xex na Sénégal am indépendance am mm-hmm, mm-hmm. légui par rapport à cela marqué na empreinte d'une manière bo xamné ne que dañ ko waroon na jox le 11 mai bi parce que malheureusement ñu ci bëri ñu ci ñu ci bëri ñu ci témoignage wara bo buñ né sax Blaise Diagne tay la anniversaire am de décès am dañuy né wa ah et il y en a qui ne connaissent pas vraiment Blaise Diagne. ah ouais malheureusement. Mm. ñi nga xamné nek sax dañuy nek ci seen biir école yi. Mm-hmm. wala rue mm-hmm. wala li nga xam ne ne nañ ko malheureusement xamuñu bu baax Blaise Diagne. Euh, il y a aussi euh, le fait qu'il soit métissé. les lébu <laughs> Ndiago. Mm-hmm. <laughs> féroce la <laughs> j'espère que nous bélier. Euh, euh, euh, ouais c'est possible hein, on ne sait jamais on sait jamais je n'ai pas retenu malheureusement <laughs> le mois mais en tout cas vraiment joli portrait dressé par Nafissa qui n'est pas là mhm. malheureusement elle s'est foulée la cheville mhm. comme quoi quand elle passe son temps à critiquer les, hommes là hein, Nafissa tu vois les hommes à distance qu'est-ce qu'ils te font ils te font faire tomber dans ta douche là hein mhm. Jai qui dit Blaise Jan était un révolutionnaire dans le bon sens du terme, un vrai patriote. Il défendait les valeurs de notre cher pays. Très très bien dit, euh, Jibinjai, toujours euh, pertinent, Jibinjai. Mhm. Comme quoi, comme j'ai dit, euh, dans la vie, euh, que tu sois né mhm. pauvre ou pas pauvre, il faut mhm. toujours avoir cet esprit de patriotisme. Il faut toujours laisser sa petite empreinte, sa petite empreinte. Ça ne tue pas, mais au moins tu as participé à l'évolution de ton pays. Ouais, c'était un très bon élève. Mm-hmm. Parce que euh, école, il mm-hmm. faisait partie des meilleurs. En mm-hmm. France mais ko bourse mu mais malheureusement il a si waat fii. suivre ay cours parce que dafa feebaroon. moom moo mon li nga moi que major de sa promotion en 1890. et major de sa promotion c'est-à-dire c'est c'est le feu c'est le premier quand on vous dit vous êtes major de votre promotion ça veut dire que vous êtes le premier. ouais mu jóge fofu dem fi que moi concours de fonctionnaire des douanes. en 1900 en 1891 mon encore le premier pour montrer que il avait des capacités intellectuelles et c'était l'un des meilleurs élèves de sa génération donc il n'a pas failli à sa mission moins défendre les couleurs du Sénégal politiquement mais aussi par rapport à cela administrativement mhm. euh, par rapport à cela pour te dire que côté bu nekk ci yone rek dina accomplir mission bi d'une manière que tu ne seras pas déçu merci beaucoup Nafissa pour le portrait du jour à 8h55 minutes on passe euh, avant 9h quand même au métier du jour qui est euh, Bintou Secrétaire. Secrétaire, c'est vrai. Parfois, on se dit secrétaire. Non, secrétaire, c'est très facile. Oh, c'est pas si facile que ça, mais secrétaire, moi, secret. merci beaucoup elle a des doses <laughs> ou il a des doses. métier par jour. Avec le sourire, le secrétaire jongle avec le téléphone, la souris de l'ordinateur et de nombreux dossiers. Qu'il exerce dans une PME, dans un service technique ou chez un avocat, sa discrétion et ses initiatives sont appréciées. Le secrétaire ou la secrétaire est l'interlocuteur incontournable d'un service ou d'une entreprise. Tout transite par lui. Accueil de visiteurs, messages téléphoniques, prise de rendez-vous, rédaction de courrier, etc. Sans répit, il passe du classement de dossiers à la saisie de textes ou du budget. La formation des services a déchargé le secrétaire de nombreuses tâches basiques de bureautique il est par conséquent plus disponible pour jouer pleinement son rôle d'organisateur, depuis la gestion d'agenda jusqu'à la préparation de réunions de travail, de déplacements, de colloques ou de salons. Le quotidien du secrétaire varie considérablement selon qu'il exerce chez un notaire, un architecte, dans un cabinet d'avocats ou une PME du bâtiment. Les postes de secrétaire de direction comportent des responsabilités plus larges. Il s'agit alors de seconder un dirigeant ou un chef de service en le déchargeant de tous les aspects administratifs. Organisé, méthodique, discret, courtois, autonome, le secrétaire cumule qualité et compétences. Il est capable de retrouver un document dans l'instant et d'organiser un voyage au plus vite. Sa présentation et l'accueil qu'il assure contribuent à la bonne image du service qu'il emploie. Le secrétaire ou la secrétaire, Bintou, c'est ce que tu fais par rapport à Monsieur Dien. <laughs> <laughs> Et eh oui, tu es secrétaire des directions euh, par <laughs> rapport à notre cher directeur, Monsieur Dien. Ouais, euh, effectivement. oui, tu, fais ce travail-là. Alors, toi qui, le fait, qui seconde Monsieur Dien par rapport à plein de dossiers, mhm. euh, donne-nous vraiment un aperçu de ce métier très, très, très, très noble. Mhm. Ce métier vraiment qui consiste aussi à garder beaucoup de secrets, mhm. beaucoup de dossiers confidentiels. C'est vrai que de les Mm-hmm. Il mm-hmm. y a des sujets ou des domaines qui sont que c'est en interne mm-hmm. tu peux pas expliquer aux autres personnes que c'est exactement ça ou ça et ça il faut nga am esprit de subtilité nga xam a jaar nit ki nga war ko expliquer ben chose c'est par rapport à ça ou ça nek secrétaire ça demande que soit da ngay goudé te da ngay il faudrait que nga ñëk ñëw ki nga patron des fois tu es obligé nga watch tard pourquoi parce que am ay dossiers au cours de la journée donc tu es obligé nga traiter avant de ngay wàcc nekk secrétaire tamit ça demande beaucoup de patience. Mm-hmm. ça demande beaucoup d'organisation. ça demande beaucoup de précision. Mm-hmm. parce que soo réelalee benn document mën na impacter par rapport au travail bi. tout à impacté par rapport à autre chose autre chose parce que par rapport à l'entreprise oui par rapport aux collaborateurs, fournisseurs, ça dépend du domaine bi nga en ce moment tout à fait que euh, secrétaire da nga organiser organisation ça veut dire que tel document fil la wara automatiquement si le ko tu dois avoir le réflexe ne fii à ko mhm, mhm. parce que bon arrêt perte temps rek the time is money. comme uh-huh. ni ñuy waxee rek. Uh-huh. lépp da nga ko wara def action réaction comme ni ngay waxee à chaque fois. Uh-huh. il faut que nga gaaw gaaw gaaw. il faut être rapide il faut le tilter. Benen bi moy très important Quand xamné ne que tu es secrétaire il faut que ngay am le sourire. les gens sen yoon nekku ci que da nga yeewu mer sa jëkkër de la dóor. il faut être aimable aimable accueillant. accueillant l'accueil c'est très important très important. oui nit ki sax même fille par exemple nous décidons par exemple que King FM du jëlati stagiaire. Mhm. la personne bu ñëwé ne dama bëgg un stagiaire. Mhm. tu dois avoir une manière de lui dire que. avoir du voilà si euh, c'est vrai que dañuy da déposer pour stagiaire mais pour le moment dañu arrêté jël recruter ay stagiaire xamna d'ici deux wala trois mois suñu par rapport la décision au directeur yi dina soumettre ce dossier c'est à eux de voir c'est-à-dire que tu sais comment tu dois savoir comment parler avec la personne comment communiquer avec la personne mm-hmm. que il faudrait que ngay ranger ce bureau que set bi ku ñëw rek mëna né fi fii y a une personne bo xamné ne que mi ngi toppatoo bureau bi en même temps tu prends soin de ton directeur mm-hmm. parce que amna na ñoo xam ne que benn cours management man ko doon def prof bi di laajte ndax seen directeur bu lay né def xal ma café da ngay bañ wala mm-hmm. da ngay nangu mm-hmm. amna secrétaire yo xamné ne que elles le font wala ils le font dañuy def xal seeni boss patron euh, café wala yenn euh, amuse bouche yi suñu bëggé et tout ça mais amna na ñoo xam ne que dañuy né ça ne fait pas partie de leur cursus wala de leur contrat d'une ko ça dépend de la personne aussi mm-hmm. y un point yi est que secrétaire liguey il faut nga am manière de comporté wé mm-hmm. parce que da ngay sa patron mais en même temps da ngay ni am distance bien sûr parce que si nous ñu ci ñuy choisir euh, secrétaire il y a une raison parce que djigéni c'est un peu compliqué euh, quand Parce qu'on passe plus de temps avec son secrétaire ou sa secrétaire mm-hmm. euh, que sa famille. Wow. Oui. T'es problème ou secrétaire gore patron secrétaire Jigen, patron gore. des fois man damay envoyer message monsieur Jean, il heure donc si ki nga que ne suis jabaram su comprendre rek il y am une répercussion si c'est une vie de couple alors que c'est le travail mm-hmm. donc milieu radio wala milieu audiovisuel mm-hmm. on est en perpétuelle communication dañuy goudé secrétaire ou daaw donc du coup il y a un matériel yi. ma mhm. automatiquement il daf ma signaler appelle moi à n'importe quelle heure. Ah tu es secrétaire de Boops aussi. voilà voilà <laughs> je pense que tu es secrétaire de plein de personnes. voilà mhm. donc par rapport à cela. il mhm. faudrait que je communique avec nous. oui toute la nuit toute la journée des fois nous gagnons comme concert yi ba 4 heures du matin si nous paraît je suis obligée de m'envoyer un un message on est rentré on est bien né, on a bien fait ceci cela. résumer les situations aussi situation ne Daouda woo ko Daouda yegsi nañ si jàmm pour que mu rassuré wu et tout ça loolu yëpp secrétaire da ko war a def ba pare secrétaire dafa war a am bàmmeelu biir. Mhm. mooy que da nga war a di garder yenn secret yi. parce que yenn patron yi malheureusement ils sont pas dans leur droit. Mhm que bureau droit de fa mhm. donc du coup a une situation où bu y yow une capacité wu nga nopi, ah, comme c'est sa vie privée a une capacité wu. garder. par exemple on va donner des exemples. Mhm. si le patron a une maîtresse. et que mhm. euh, tu sais que le patron a une maîtresse. et que la maîtresse elles ont l'habitude en plus de venir faire copine copain. <laughs> avec la secrétaire et même de demander à la secrétaire alors t'allais là est-ce que est-ce qu'est-ce qu'il a fait est-ce qu'il y a eu d'autres femmes qui sont arrivés. Mhm. Donc, tu dois faire motus, bouche, cousue, ne pas rentrer dans les affaires privées mhm. du patron. Des fois, ça, malheureusement, dinga que complice parce que su Jabaré, jabaram ah ah waree pourquoi tu vas être complice <laughs> su Jabaré, jabaram waree ñëw ñenn un yi dañuy jouer le jeu uh-huh. parce que dañuy xamné que jabaram mingi ci bir, maîtresse am mi ci tu es obligé nga def semblant allô foo ne euh, monsieur vous êtes où Mon ne la nekkuma fi et tout ça nga def semblant raccrocher ce téléphone né ko ah soxna monsieur X il est sorti il est sorti ou bien il est occupé voilà on va continuer juste après le top de 9h parce que là c'est tellement intéressant que j'ai oublié qu'il est 9h <laughs> sur ferme King FM, il est 9h. King FM. La matinale. King FM 99.4. le secrétaire ou la secrétaire est mhm. un barrage entre aussi euh, le patron et l'extérieur. L'extérieur, ça peut être la maîtresse, l'extérieur, ça peut être la famille qui veut tout le temps demander de l'argent, mhm. l'extérieur aussi, ça veut dire les gens qui, demandent, à être reçus par le patron ou bien euh, <laughs> les personnes euh, à qui le patron doit de l'argent aussi. Wow. Oui. Donc par rapport à cela, secrétaire bi moy endosser lepp lepp mm-hmm. lépp des fois patron bi dina nek ci ben humeur bo xam nek ne la x. après nga ñëw nga communiquer x mu ñëwaat ne waxuma x y la wax. Mm-hmm. par rapport à cela yow ya endossé faute bi parce que dañuy ne yow la. Mm-hmm. des fois patron bi dina def ay erreurs yo xam ne que comme que suivi de dossier secrétaire bi mo fi def. secrétaire bi lañuy wax mo joom wala mo def yenn erreurs yi. secrétaire tamit dafa am ben comportement bo wara am façon ni ngay solo parce que nit vous avez fekk la nga sol yenn tenue yi dañuy né mais qui secrétaire particulière. voilà. Mm-hmm. ça veut dire que toi et ton patron vous faites euh, crac crac boum boum à côté mm-hmm. dans le bureau. on vous connaît. ah ouais par rapport à cela secrétaire. vous solo yenn tenue rek dinañ xam yow liguey mo la fi indi wala merci voilà secrétaire tamit il faudrait que nga xam sa entreprise qui muy doxee parce qu'il y a des gens yoo ont que dañuy woote pour am ay information mhm. suñ la laajtee Fatim au oh, banner les animé nga nekk fa c'est-à-dire nga petit ngolo li ci donne pas la bonne information ba mhm. pare les gens dinañ laajte kan moy assistante diw dinañ ne kii elle est même pas capable ñu communiquer yenn information mhm. alors que tu dois savoir ban département, ñaata département ñaata personne ñoo nek King FM kañ nañ ko organiser et tout ça par exemple suñ ma woowee di ma laaj côté commercial qui gère ça comment ça se passe partenariat mun na la ci jox ben avant goût bu ndaw après ma orienté la ci ki nga xamné ne moy responsable commercial bi moy Zal. tout à fait des fois ñu bari par exemple suñu bëggé gis DJ Boubs c'est évident que. automatiquement rek dañ ko wara gis parce que je suis son assistante mm -hmm. alors que c'est pas évident mm -hmm. des fois il a d'autres obligations amna yenen situation yu mu gérer mm-hmm. il a genre 30 minutes pour RFM mm -hmm. il a une heure de temps pour King FM mm-hmm. kooku bu naree ñëw wara suivre yenn dossier nga ci ci bolé di ko ci tégal yenen problème wala yenen situation mm-hmm. alors que yow sa bopp mun nga ko régler mhm. parce que ben jour amna ben message bu ma envoyé DJ Boubs pour liguey bu bari mhm. mu ne ma il faudrait que tu prennes tes responsabilités que tu gères les <laughs> responsabilités gère <laughs> lépp munu ma ko gérer il faudrait mhm. que amna yo yoo ne que tu prends nga gérer ko amna yo yoo tamit nak c'est évident que c'est le boss parce que bien sûr bien des fois bu vous mhm. du vous am continuité effectivement donc par rapport à cela secrétaire mu un métier bu passionnant mhm. mu un métier qui a nek avantages comme ay inconvénients mais le point bi nga nek le primordial bi essentiel alors, euh, juste une petite info, hein, euh, il y a Monsieur Atepa, il a un secrétaire, bon, il en a plusieurs, mais euh, je connais l'un de ses secrétaires, c'est un, un homme, mais c'est-à-dire qu'il est tout le temps stressé. Mhm. Il est stressé d'une force parce que Monsieur Atepa, il voyage beaucoup. Mhm. Donc, vous avez aussi les horaires. Mhm. Imagine, Monsieur Atepa, il est parti à Taïwan, son secrétaire, il est, quelle heure à Taïwan, et son secrétaire doit être night and day connecté à lui, que ce soit sur Internet, que ce soit par rapport au téléphone portable. Donc il peut être 8 heures du matin là-bas et il, peut, il est 4 heures du matin. Il a besoin d'un dossier, par exemple, ou bien que le secrétaire lui envoie euh, des documents. Le secrétaire se réveille à 3 heures du matin pour aller au bureau mhm. à 4 heures du matin, le lui envoyer par rapport au décalage horaire. C'est le même cas euh, que M. Djanandiaï. Hein. Il, a une, il en a plusieurs. Il a une secrétaire que je connais, c'est une femme, mhm. mais euh, elle par rapport à ses voyages, mhm. par rapport aux organisations, elle aussi, elle est tout le temps sous tension et il y a tellement aussi de demandeurs. Mhm. Quand on les connaît, ah, vous êtes le secrétaire ou bien la secrétaire de tel tel. Oui, est-ce que je peux voir votre patron J'ai un projet, mhm. j'ai un document à lui soumettre. Ben non, ce sont des grands patrons, ils voyagent beaucoup, ils brassent énormément d'argent. Ce sont des personnalités publiques et puis euh, voilà, des personnalités aussi africaines dans leur domaine et euh, beaucoup de gens passent par le secrétaire ou la secrétaire pour essayer de les copter. Et tout le temps, ils se disent, mais vous ne savez même pas à quel point il y a énormément de demandes. on est sous pression mhm. tous les jours que Dieu fait. On vient avant le patron et on descend après le patron. Mhm. Ce que tu as totalement résumé. Imagine, toi, c'est un, petit euh, consortium par rapport à ce que M. ya a ou bien pas. Mhm. C'est eux, c'est puissant 100. C'est-à-dire, c'est toi multiplié par 100. Tu vois monsieur Youssou Ndour moom am secrétaire bu góor. Mhm. te da koy gis à chaque fois day valser entre deux day nek RFM day nek King F fii euh, groupe Future Media di nek tabit cabinet. Mhm. au début dama ne wa lui cabinet alors que dama faté woné que monsieur Youssou Ndour mi ngi ci ministère donc du coup ce boss bu waree liggéey réservation yi. oui lépp loo xam ne par urgence urgence. décalage horaire. moo à chaque fois mag daf may romb ma li nga dof wala li nga dé <laughs> <laughs> da day jékki saa rek ñëw ne ma est-ce que ça va parce que xam nañ pression bi ngay nekkal. parce que bu monsieur Dieng stressé. Mhm. day wàcc ci man automatiquement. Mhm. bu Daouda stressé mu wàcc ci man automatiquement. Mhm. c'est des boss yoo xam ne ne que dañu yanu benn liggéey. man dam leen di wàcceel wala wàññil benn partie wu liggéey bi. mais tamit on est ensemble. un stress sama stress la. un mhm. liggéey sama liggéey la. Mhm. parce que suñ je joxee délégué ma rek man maa def suivi après. c'est des fois par rapport à plein de personnes pléthore de choses à faire il y a tellement de communication des fois mu am jiwatloo des fois ñu am réeroo des fois ñu sax meroo aussi une minute mais après lépp dañ dans le cadre du travail ñu avancer parce que c'est pas à nous. Et le secrétaire est, ou la secrétaire est mhm. assez détestée par certaines personnes. parce que quand le patron dit non, je ne veux pas voir telle personne, non, je suis occupée Mhm. Les personnes qui viennent pour voir le patron ne comprennent pas. Mhm. que la secrétaire ou le secrétaire a juste agi en fonction des ordres donnés par le patron. Ce n'est pas elle ou lui la faute. Mais malheureusement, youtube ci comprendre. Pourquoi Parce que j'ai besoin de voir Fatim O. manel Fatim O mënuma le jox numéro parce que c'est un numéro privé. tout à fait su et communiquer le message Mais toi tu as autre chose à faire. tout à fait par rapport à cela. Mhm. la personne me relance. donc dañuy dem ba yaakaar ne que da nga bañ da nga soxor wala wala faare woo leen wala tu as changé. Mhm. alors que c'est pas le cas. Mhm. y a des choses yoo xam ne ne que wala y a des domaines wala y a des affaires yoo xam ne ne que c'est interne tu peux pas expliquer. Mhm. parce que bu fekkee ne DJ boobu su tonne de messages yi may recevoir par jour. du ko sax am jot lire pour te dire que il ne lit pas son mail. damay obligé jël suñ mako ko transféré ma résumé ko mhm. par message mhm. di bind di envoyer mhm. bu togué di ko lire yi nga xamné que il peut le faire il gère yenen yi mu mettre en ko en attente pour te dire que c'est pas toujours les secrétaires c'est les patrons ñom par rapport à ces niveau de vie ces niveau de vie. ñuy dawee am yenn yo xamné que malheureusement mën naa ne ay détails la si mala da fay nek lo ne ne que da c'est le très bon mot Jibinga est sur le Facebook de King FM euh, qui intervient. Ah, au Sénégal, on n'a plus, on plus l'habitude de voir une secrétaire, un métier trop sensible et très important, mais malheureusement, le secrétariat est maintenant comme le marché Sanda. Ga. Euh, qui dit Il est loin d'être facile le métier de secrétaire. Je suis secrétaire de direction au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je commence tôt et je termine tard. On rencontre des problèmes euh, des fois, surtout quand tu es le secrétaire spécial. C'est pas chose aisée. Effectivement. Euh, mais Miko qui dit J'aime bien ce métier. J'avais été secrétaire sur deux entreprises différentes. C'est un métier difficile. Antangum, euh, salut les queens, nice, not Europe, mais certaines d'entre elles sont tellement arrogantes, on dirait qu'elles n'aiment pas leur boulot. Et oui, c'est vrai. Euh, quoi d'autre euh, sur le Facebook Dibindiaï qui revient avec une secrétaire doit être au fait de l'entreprise et maîtriser au maximum le fonctionnement des départements de l'entreprise. Gamou Barsassam, faut bien écouter Bintou, elle parle en connaissance de cause. Moi, j'aimerais avoir une secrétaire <laughs> comme toi. Mm. Ndai Katissal, des fois, si le boss n'est pas là et il y a des blèmes. Tu es confronté à prendre des décisions. Et oui, ce mhm. qu'on appelle prendre ses responsabilités. Euh, non, une fois, un prestataire est venu. Euh, une, au, boulot, deux fois, elle est revenue pour voir le DAGE. Je lui ai répondu qu'il est occupé et il a fait, il a fait, euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un problème, c'est-à-dire il a fait un scandale et m'a dit, je ne suis pas venu voir le président. Oui, euh, il y, a des gens qui appellent. Ah ben oui, passez-les-moi, il n'y a pas de souci, c'est freestyle. Au 88 628 99 90. Allô Oui, pas pardon. Oui, bonjour. Ça va, c'est Mohamed depuis Kolda. Oui, Mohamed depuis Kolda. Ah, bienvenue. Ça va, comment vous allez Oui, très bien, merci, c'est un plaisir. Je parler d'un métier qui est noble, qui est juste beaucoup de travail. Tout à fait. C'est juste, il y a des secrétaires qui sont aussi un peu compliqués. Mm -hmm. Je vais un secrétaire qui est dans son téléphone portable. Tout à fait hors de son travail, parler, servir, et toi tu es là, attendre, et toi aussi tu es pressé. Tout à fait. Et là aussi, j'ai un problème pour vous devez ouais, c'est pour cela que j'appelle. Euh, ah. Merci beaucoup pour votre contribution. Euh, je <laughs> Nafissa, elle n'est pas venue, elle s'est foulée la cheville. Tu sais qu'elle oh. passe tout son temps à clasher les hommes, j'en suis sûr, il y a certains hommes qui ont fait du... Non, non, non, non, non, <laughs> euh, euh, Allez, au revoir. Merci beaucoup. Et eh bien des choses à colda Ouh, si en région on nous écoute, c'est mhm. jackpot pour nous. 9h14 minutes, c'est très bien. Bah, écoutez, appelez-nous hein, au 88 628 99 90. Aujourd'hui, c'est open line, open téléphone, il n'y a pas de souci. Alors, Dibinda qui revient toujours, qui dit que c'est une formation à faire, mais hélas au Sénégal, il y en a qui recrute par copinage ou lien de sang. Eh mm. ouais, ce n'est pas faux, Jibinjai. Ce que tu viens de dire, toujours aussi percutant et pertinent. Mm-hmm. Qui d'autre euh, Manuel Fonso qui dit c'est secrétaire illégal, WhatsApp, Facebook, avec Imorek. Eh ouais, eh ouais, c'est vrai, hein, parce qu'il y a des secrétaires vraiment. Euh, Georges qui dit Mais Fatim, être secrétaire, c'est pas facile, tu as toujours tort. Et c'est dur, c'est vrai. Ce n'est vraiment pas évident. Même parfois, le patron, il est de mauvaise humeur. Et alors là, toute sa mauvaise humeur, il le met sur toi et toi, tu es obligé de gober, mhm. de ravaler. Euh, ton orgueil vraiment et euh, de rester professionnel. Ce mhm. n'est pas évident du tout. Mhm. Merci beaucoup pour euh, métier Bintou. et eh ben, on est tombé pile poil sur <laughs> ce que tu fais de gauche à droite par rapport à plein de personne. Euh, on continue toujours en musique euh, avec Oumou Sangaré, Yere C'est parti, et puis euh, on va passer juste après à l'horoscope du jour, et puis à table, on cuisine aujourd'hui quoi, je ne sais pas. 34 minutes. Sénégal REC. Et eh oui, vous aurez cet avant-goût en live and direct ce 24 mai au King Fat Palace. Un événement King FM Ndour en concert. Et eh ouais, ça va être de la bombe. Entrée 10 000 francs, VIP 20 000 francs. Comme quoi, c'est donné quand même pour du Ndour 24 mai, n'est-ce pas, Bintou? Wow, entrée, nyari 000 VIP, nyenti Du yomb

Espèce de petit sapin. <laughs> Allez, horoscope du jour. Et n'oubliez pas aussi que euh, pendant le mois de Ramadan, il y a le festival Salam de Nour aussi. Voilà, en passant. Il est allé au Maroc récemment pour voir le roi Mohamed VI et tout ça. Forcément, c'est une collaboration entre le Sénégal et plusieurs pays maghrébins par rapport au festival Salam pendant le mois de Ramadan. Allez, c'est parti pour l'horoscope du jour. Horoscope du jour. Bélier. Soyez vigilant car vos préoccupations pourraient prendre une place dominante dans vos pensées. Vivre dans l'anxiété n'est pas quelque chose de simple pour une personne. Alors si vos préoccupations sont trop envahissantes, il vous faudra impérativement réagir de façon à vous extérioriser. Oui, euh, sauf que taureau, au travail, euh, vous serez moins sérieux. Euh, et méticuleux qu'à l'accoutumée, vous aurez envie de prendre du bon temps, de discuter avec vos collègues. Les pauses café et les pots pourraient se multiplier en cours de journée. En soirée, prévoyez donc une sortie entre amis. Gémeaux, vous changerez à toutes sortes de choses qui vous font du bien, comme les vacances, les voyages, etc. Vous aurez l'esprit ailleurs et il vous faudra sans doute faire revenir sur Terre à quelques occasions. Vos pensées seront alors vous aurez tendance à vous égarer dans vos responsabilités. Cancer, dans vos relations, des conflits persistent, mais les positions commencent à s'assouplir de part et d'autre sans tomber d'accord. Surtout, vous arrivez à discuter calmement et même à plaisanter. Continuez, exprimez-vous. Il est primordial que vous ne gardiez pas tout pour vous. Lion, vous aurez le goût de nouvelles responsabilités. Vous aimez probablement ce que vous faites, mais l'idée de nouveaux défis s'installeront clairement dans votre tête. Il semble qu'il y a longtemps que vous n'avez pas entrepris quelque chose de nouveau et aujourd'hui, vous le ressentirez d'une façon toute spéciale. Vierge, il ne sera pas toujours facile de faire entreprendre, de faire entendre pardon, votre point de vue dans le brouhaha de ce vendredi bien rempli, mais vous bataillerez ferme. N'y laissez pas trop d'énergie quand même. Nombre de choses qui seront décidées aujourd'hui seront rapidement remises en cause. Euh, balance, vous profiterez de cette journée pour enrichir vos liens avec les personnes que vous aimez. En ce sens, vos actions seront clairement volontaires et très bien ciblées. Par rapport au personnel, ils seront tentés de dynamisme engageant et toute autre action évolueront autour de l'entraide. Balance. Vous ne perdrez pas une miette de ce début de semaine. Au boulot, vous êtes efficace, capable de trancher vite et bien, sans altermoiement. Et même si votre vie sentimentale est déjà un poil compliquée, vous ne dites pas non à de nouvelles rencontres. Scorpion, vous serez aimant et affectueux et vos efforts viseront principalement à créer ou à approfondir certains rapprochements. Paradoxalement, c'est la perspective d'un éloignement prochain qui accentuera aujourd'hui votre besoin d'une plus grande proximité avec vos proches ou vos, collègues de travail. Sagittaire, au boulot comme dans votre vie personnelle, vous rechercherez des partenaires stimulants qui vous défient et sont capables de vous tenir la dragée haute. Attention à ce qu'ils ne vous malmènent pas trop quand même. Une association réussie ne doit pas tourner au pugilat. Capricorne, votre lit sera votre petit nid douillet et c'est peut-être même là où vous aurez envie de passer la journée. Il vous faudra donc être particulièrement raisonnable et voir vos responsabilités car ce n'est vraiment pas l'envie de l'envie de paresse qui vous manquera. Verso, vos relations redeviennent plus franches, plus directes, plus saines. Votre morale repart en flèche, votre capacité à vous projeter dans l'avenir également. Vous avez une furieuse envie de faire la tête. Ça tombe bien, <laughs> la soirée vous tend les bras et les solos pourraient jouer au tombeur. Poisson, vous serez poussé par des pensées brillantes, votre imagination sera au paroxysme et tout ce que vous entreprendrez relèvera révélera d'idées de génie. Si vous œuvrez dans un domaine artistique et si vous êtes artisan de métier, vous allez carrément créer un chef-d'œuvre ou des chefs-d'œuvre. C'était l'horoscope du jour de ce lundi 15 mai. Désolé Baba Karsamba, par rapport au lion, on est déjà passé parce que le temps nous est compté, il est 9h39 minutes. Coucou à Fadiou Fidjouf euh, qui est secrétaire de direction. Elle a dit que c'est un métier prenant. Un coucou à Adama Junior Gaï, Radisen, tous ceux qui nous écrivent à travers le Facebook euh, de KingFM. Alors, euh, une petite news, people. On parle de MHD. Il se peut qu'MHD fasse un featuring avec Stromae. Mais Oui, mais bon, ça ça, l'empêche pas de faire des. Il, va pas sortir d'album. Mais s'il fait des featuring, si MHD lui dit bon, je veux faire un featuring avec toi mhm. pour mon album, l'album MHD, ah, c'est différent, c'est différent. Artiste oui, oui, nous, Dal, ben, on est comme ça. Hein. Quand on sent quelque chose, on peut faire un featuring, mais ça ne veut pas forcément dire que on va travailler pour nous-mêmes par rapport à un album. 9h40 euh, minutes. Il y a Nafsa qui vient de pointer son bout du nez avec euh, sa jambe euh, un petit peu. Hein, <laughs> Mahala, tu passes ton temps à critiquer les hommes, à, à les provoquer, à les menacer. Eh oui! Mais bon, euh, voilà, bah, tu vas pas être à l'antenne. Hein. il est 9h40 minutes, tu vas pas dire bonjour aux, internautes. Hein. c'est interdit. Tu vas le faire. Tu fais la matinale demain. Si tu le fais, tu fais la matinale demain. Ça, c'est clair. Ok, d'accord. Elle me défie. Demain, tu viens à 7h du matin pour faire la, <laughs> la matinale. Les internautes ont demandé après toi, Nafissa. ça. Bah, assieds-toi, hein, dans la mesure où tu es là, euh, même si tu es là euh, pour ne pas être là. tu peux faire un coucou. Zoom sur sa tête de macaque. <laughs> Zoom sur ta tête de. <laughs> décérébré, zoom sur sa tête de fatigué, zoom sur sa tête de zombie. Hein, Avant que je te Moi, tu m'as pas manqué, sincèrement. Nous, on était très bien dans la matinale. Sans elle, on était très bien. Non, non, non, vous étiez pas bien. Vous étiez toutes net. Pas du tout. Au contraire, on avait la pêche. Même euh, Daoula a dit Mais Fatima, qu'est-ce qui se passe T'as trop la pêche, quoi. Euh, j'ai dit Parce que je me suis bien reposée pendant ce week-end. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Alors, je me suis ramassée dans, les, dans, les, dans mes toilettes ce ah. matin. Mm-hmm parce que de ma l'a en fait j'ai un truc en plastique que je mets pour mhm. éviter de taper. ouais c'est ce qu'on appelle euh, les euh, anti-dérapants. dérapants voilà donc euh, j'ai je me suis réveillée direct j'ai filé mhm. et je me suis ramassée D'accord. du coup ça j'ai le pied enflé qui mhm. fait très très mal et il y a Divindia qui dit laisse-la nous montrer sa jambe donc lève-toi montre ta jambe à tous les quelqu'un les internautes voilà zoom sur la jambe de Nafissa Ok, je te tiens à la jambe pour ne pas que tu te fasses encore plus de mal. Zoom sur la jambe de Nafissa. Non, je fais pas exprès, je te promets. Zoom sur la jambe de Nafissa. Bah, shérif, zoom. Vous allez pas rentrer, oui. Ah, bah, eh. eh, mais si. Ah, bah, tu peux pas zoomer. Mais et mes ongles mal faits. Oui, mais voilà, vous voyez, preuve, voilà, la preuve de Nafissa, c'est là. Ok, je peux la tolo un peu, je peux tolo la jambe. Hein ça tape sur la chambre. Monsieur Dien, euh, au secours. ah, monsieur Dien. Hein? <laughs> Ici, c'est pas Monsieur Dien, c'est moi. <laughs> Boubacar Diallo, au secours. <laughs> Ici, c'est moi. Matinale, c'est ni Monsieur Diani. Aujourd'hui, ça m'a fait mal. Mon métier du jour, oh. secrétaire. Ah, il fallait que je parle. Mon portrait du jour. Oui, oui, oui. Vous avez empiété dans ma vie. Mais on a empiété dans ta vie. Tu es au bout de ta life, là, maintenant, actuellement. Et au bout de sa vie, mais elle empiété sur ma vie. Bon, ben, Nafissa, ben, merci d'être passé. et nous montrer ta jambe. Parce que... tel

Quel repos médical, on va voir ça. Tu te transformes en docteur maintenant. Euh, ah, je vais regarder ta jambe. <laughs> ça va être clair et net. en tout cas, n'appuie pas avec moi. Bisous, ciao. Je retourne dans mon coin. Alors, même euh, ça ne part pas parce qu'il y, y, a une discussion très intéressante. Oui. Euh, qui dit qu'il ne veut pas ah, prendre une deuxième femme. Moi, j'étais contente. Aujourd'hui, j'étais fière de lui. Ah oui, vraiment, je suis fière de ton mari. Et euh, je suis fière de toi. Parce que je me dis que le travail, le gros du travail, c'était elle. Mhm. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, son mari la respecte et ne veut pas de deuxième femme. Il ne veut pas de deuxième femme. Tu Fourbi, vraiment, 300 millions, y ngeen dégg, yi mu maye ci hôpital bi, tax ngeen di Ci Noboulène, mhm. il aime sa femme, mhm. elle lui a fait un gosse. Donc, mhm. calme-toi. Un gosse très mignon d'ailleurs. Voilà, et, elle est super belle. Elle est, jolie, jolie, Elle est super jolie, elle est classe, elle est raffinée, elle est posée, elle parle doucement. Doucement, eh, la... Ah. J'en suis sûre que son Instagram, ça a dû exploser. Ah, Donc, du coup, il s'est dit, il eh, faut arrêter là, ah, les filles. Hein. Laissez-moi tranquille. Mais c'est clair, c'est clair. Gourde, dégueule, parce que de fois, le mot bogue, le mot te da ñaan te daf ko ñaan yalla je ne veux pas avoir de deuxième femme. <laughs> Bintou regarde ma Bintou elle elle a l'air désolée genre mais. mais Gor, gi si ñaar fu toj pourquoi elle ne veut pas avoir Bintou waxal. mais lui, fu mu toj. Hmm. bëggul am ñaareel parce que dafa nopp jabaram. franchement ma wax. waxal su ma waxee dañ may dàqaat. non duñ la dàqaat dañ may dàq ça dépend de la manière dont tu vas le dire. de demande d'explication bi laa ciy bañ. ba léegi nag nga ne góor yi si jàll lu tax yow toi tu n'es pas d'accord quoi. pourquoi muy wax loolu lu muy wax loolu. mais parce que il a confiance en lui-même et à sa femme il aime sa femme il ne veut pas une autre nana. parce qu'il est harcelé. kon bu mu juum ba message à gauche wala à droite bu mu gis benn genre cëfër cëfër bu pop bu son. na réglé mhm. na réglé carré. yam mais su ko waxee c'est parce que réglé na. moo gën ci moom de. Ah. parce que instant bii nii ah il y en a qui en font un défi il y a oh. des filles qui en font un défi Boubar. baax mm-hmm. eh, eh, parce que gis mm-hmm. nañ fi scandale bu pacha Nous mm-hmm. nous en <laughs> mais nous Peut-être qu'il est fatigué. Et moi, je me dis, et là, en ce moment, il est victime de harcèlement. Ah, ça, c'est clair. Parce que soudain, mais bon, ça veut dire qu'il y a un truc là. mais oui, Daouda, mi nga xamné joxéwul sa big ci hôpital bi dañ harcelé. <laughs> C'est les hommes qui sont devenus je, vais je vais tuer. Voilà. Donc, eh mais les hommes qui sont devenus très chers, té jigéen ñi dañu bari qu'on se dise la vérité dañoo lamb dañoo lamb dañoo ñàkk fuda tolloon nañ ci moment boo xam ne ne dañu ne woon jigéen yi ñooy yéeg ci kaw garab yi foofu nañ toll mais tejeul say barrière sa rek mais donc ça ça veut tout dire hmm. ça veut dire euh, pour hein, les filles qui sont en train de se hein, faufiler à gauche à droite là il ne veut pas de vous pour le moment hmm. voilà après on ne sait pas de quoi demain est fait mais en ce moment ben, écoute euh, il ne vous aime pas. Walisek s'est mis en public pour dire J'ai la plus belle femme. Ma femme fait partie des plus belles du mm. Sénégal. Mm-hmm. Oui, toutes les qui étaient là se fatiguaient. Wali, wali, wali. Ça, ça, a dû leur faire mal. Mhm. Donc, euh, vraiment, respectez-vous un peu. Ah, un homme marié, c'est un homme marié. S'il mhm. euh, si vous aimez, il vous aurait marié à la place de l'autre. C'est clair. Donc, euh, voilà, je me dis, moi en tout cas, je, l'appuie hein. très très fort. Man, je l'appuie très très, fort. il 300 millions ah non c'est catastrophique <laughs> c'est catastrophique ben oui ben quand je vois des commentaires genre non Gourde, dafa war a 2 3 4 5 ouais ben faut arrêter les, les, les garçons faut arrêter réfléchissez au contraire góor de dafa war a xam lan moo ko jig lan moo ko jigul góor dëgg dafa wara xam bopam góor gi si ñaan dafa xam bopam ne mom nee jabaram doy ko buggul ñaanul yalla tak deuxième femme comprendre ngeen fumay waxe waxee yi léegi nak yeen c'est n'est que go voilà avoir deuxième troisième femme c'est-à-dire euh, avoir un harem que yow da gérer parce que da nga am pour moi, sincèrement ça n'a aucun sens un homme, un vrai homme, ce n'est pas une question de polygamie, c'est une question de savoir bien se gérer, gérer sa famille. C'est pas une question de pluralité avec des femmes ou bien montrer que voilà, je peux avoir n'importe quelle femme qui Non, non, gourde goumom, c'est pas ça. Quand vous parlez à vos parents, quand vous parlez à vos papas, quand vous leur demandez la définition de gourde, je ne pense pas qu'ils vont vous sortir ça. On est d'accord Il faut être polygame. En ah. tout cas, moi, je me dis, euh, même la, comment on teste la virilité d'un homme, c'est sa capacité à rester avec une seule femme. Moi, c'est comme ça que je teste. Hein. Ah. Maintenant, si tu es là, à gauche, à droite, tu tapes ici, tu tapes là-bas, tu viens ici, Kong Kong ici, Kong Kong là-bas, mm-hmm. pardon, mm-hmm. tu es zéro non ci zéro góor dëgg mom c'est pas une question am ñaar daal li mu fi def dal yëfu góor deug la waxuma la loolu amna khalisam il est dans le social mhm. il nous a montré que c'est quelqu'un de mhm. bien mhm. waxuma la loolu nga taxaw devant tous les quelqu'un ñëpp di la déglu tout le Sénégal nga ne buguma bugguma ñaareel ah way maa nekk maa maa ñee jabaram ah je la vie et en plus j'aime pas parler religion Radisson euh, vient de dire en plus l'islam ku ko mën la wax c'est-à-dire que est-ce que tu as la possibilité d'aimer de la même manière avoir les mêmes sentiments par rapport aux femmes que tu as c'est impossible c'est-à-dire que l'islam daf <laughs> équation beaucoup d'hommes sont rentrés dedans donc est-ce que vous êtes en train vraiment de suivre la religion eh ben voilà, il n'y a pas mystère boule de gomme. Réfléchissez, je ne vous donne pas la réponse, que vous connaissez déjà la réponse. Si vous, avez, si vous pouvez aimer deux, trois, quatre femmes de la même façon, de la même manière, les gérer toutes de la même façon, de la même manière, élever leurs enfants tous de la même façon, de la même manière, alors là, si vous le faites, c'est parce que vous êtes God. Hein. Vous êtes Dieu. Et puisque vous n'êtes pas Dieu, sincèrement, c'est zéro. Pointé. <laughs> <laughs> <laughs> Fatim, quand on parle de Marie Rec, elle nous parle avec un Wolof purement clair et net. Ah, ça, c'est sûr. ah ben alors, donc la définition de gourdegu, ce n'est pas avoir plusieurs femmes ça ma wax leen ko muy mu mu nekk seen bi Gourdegu, ah. pas ça la définition. en tout cas limitez-vous à mm. vos femmes. Mm-hmm. arrêtez les tromperies. Mm-hmm. vraiment. en tout cas moi je félicite vraiment góor gi hein, euh, Mandou tout ça là euh, point barre. Voilà, moi je suis dans la monogamie, je suis pas dans la polygamie. Maintenant après être dans la polygamie, euh, ce n'est pas méchant. Mais dans la mesure où tu fais exactement pareil pour tout le monde. On est d'accord, Bindi Ils peuvent pas. Parce que je sais que toi, tu es une polygame. Dire, ah, non, deuxième, troisième femme, ça, ne te dérangerait pas. Non, non. <laughs> Bintou. c'est clair et c'est net. Mm-hmm. En tout cas, l'humour, c'est bien pour lui. Mm-hmm. Mais il ne fallait pas le dire publiquement. Il fallait gérer en interne. Mm-hmm. Parce que un wow. bini, dans une situation. Bon, comme Fatim, fille, le nubri, top fille. Wow. Dit wow. Le lendemain photo yi commencé yep, di mais tu vois des kilifa yoo xam ne que dañuy ne man kilifa laa nii la patati patata. Mm-hmm. man je suis d'accord que que tu sois monogame que tu sois polygame man ça me dérange pas. Mm-hmm. ça me dérange pas. bu fekkee ne tu es polygame gère tes femmes d'une manière bo xam ne c'est c' équivalent mm-hmm. Bo joxé ki kër jox kii kër jox kii oto jox kii oto loolu mooy wane ne que góor fulla à dire que ñom ñaar man ak ça amuñu fitu taxaw di la biñ wala di bicarniko wala di def yenn affaire yi on ne le fait pas parce que yow kilifa nga ci sa biir birker mais bu fekkee ne tu es c'est ton droit y a pas de souci mais nekkee homme public y a des choses à ne pas faire parce que xamul demain y a qui le disait voilà aduna dafa gudd mm-hmm. te comme ni nga waxee. am sa xarit yu dañ ci ay éviter parce que la Nafisa mi ngi nii macha allah dafa rafet dalay romb rek nga ne oh il faut ma xam ko automatiquement xam nga. Mhm. ngeen dugg si oto yàqu yi après suba internet bi yàqal la fii. Mhm. ay problème la bu fekkee Nafisa am na hauteur ak capacité moom am na sutura. Mhm. tey na réglé la am na ñoo xam ne ne que Bintu melul noonu. oui de pande comme si mais bi ça lui fait ni chaud ni froid. ah y a des filles qui ont maintenu loolu merci mais les chantages. les chantages c'est à un moment ça a explosé euh, le net hein. Mm-hmm. les les hommes mariés qui viennent qui se font filmer. et mm-hmm. après qui finissent euh, sur le net te nag lu mettre des d'effet day ñu encaisser leen ba pare man looloo ma ci parce que vous parce que bu a yow tu as fini sur internet sans pour autant avoir donné un copec mais d'effet fekk jot nga joxe 5. cinq. Mm-hmm. xam nga nous continuons le chantage nous nous maar nous da ngay porter plainte affaire bi finalement euh, et puis voilà quoi c'est mm. C'est vrai, mais en tout cas, laissez-le tranquille. Hein. Il est amoureux de sa femme, voilà, c'est tout. 300 millions nous sommes am nous am fayda. bëgguma la ma bañ la man tamit ma dox sama dox. waaye góor duñ la mës wax la <laughs> buy la non je ne t'aime pas. xam nga bëgguma la la ko mais bu sens bu rafet la ko waxee. diplomatiquement. voilà avec vraiment beaucoup de diplomatie. de classe et tu verras toujours les brebis galeuses qui vont lui envoyer un message mais toi pourquoi tu as dit ça. oui. oui pourquoi tu as dit ça. Quand toi et moi on n'est pas ensemble on est on est ensemble mais xam nga rek. Hmm? Le ciel est orange. Non, orange marron là. Vraiment, des fois je me dis comment elles font pour gober autant de bêtises. En tout cas, 9h53 minutes. Gorgi, si moi je suis avec toi. Allez, Gorgi Allez, Gorgi Alors, les internautes, euh, ah, les hommes, ils commencent. Gay RFM. Nela. Ngani jam na ben quatre femmes inshallah ha mais il faut que vous sachiez que on tend vers la perfection on ne peut pas tout faire de manière parfaite donc seul Dieu peut nous aider à travers nos actes la mine donc n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de filles de ce fait on est obligé de qui vous a demandé que vous êtes obligé Non, mais attendez. On est obligé de prendre Sénégalais. On va prendre trois les Chinois. Vive la polygamie. Qui vous a demandé qu'on avait. Non, non. Qui vous a demandé tout ça Hein mais attention il eh, y a d'autres nationalités il n'y a pas que des Sénégalais ah. c'est ah, ça ce qui est dommage. Euh, Maître le juriste, pas une femme pour moi puisque euh, je le peux. Euh, Paris Style SN, Koubouke Djamom, ne Yamti, belle femme, c'est mieux. Mais il y a d'autres nationalités, il n'y a pas que des Sénégalais. Franchement. Vraiment. Si vous cherchez musulman, là, il y en a partout, même Gambien. Là. ah, les Gambiens. Les Gambiens, les Gambiens sont gentils. Voilà. Le Gambien préfère euh, prendre un vélo et acheter une Bentley à sa euh. femme. Si les filles, vous avez des choses. Si tu mhm. as Mali. Ouais, mhm. vraiment. Mais est-ce que vous savez que les Gori, que dañuy opter au départ pour Ben mais li ñuy dund ak sen jabar mo li ñuy obligé ñu dem wouti ñaarel mais pourquoi obligé si vraiment ça ne va plus avec votre femme divorcer mais c'est aussi simple que ça est parce que il y a les enfants tu vous pensez que les enfants sont déjà morts d'un divorce merci Merci. Et des fois, ils sont même mieux les parents divorcés que les parents ensemble. Parce que ngay ton père qui ignore ta mère mm-hmm. ou ta mère qui insulte ton père, mm-hmm. excuse-moi, euh, tu aurais préféré être tranquille et ne pas avoir tout ça. Ben oui, tu divorces euh, et puis voilà, voilà euh, quand tu revois une autre personne et puis tu voilà, tu eh ben oui, mais rester toujours dans un mariage qui ne va pas du tout à cause des enfants ou bien à cause de la famille. Mon ami, quand tu as AVC, là, est-ce que la famille est là pour prendre ton AVC Non. Quand tu as des problèmes de tension Non. gauche à droite et quatre femmes. Qui est, qu'est-ce qui est le plus judicieux euh, Laissez Pour moi, c'est que vous C'est la même chose. Parce que pour moi, un homme qui a quatre femmes, mhm. ça veut mhm. dire que dans ta tête, ça, part de gauche à droite. Mhm. Parce que cette loulaine, avec les hommes mhm. qui ont quatre femmes, ils mhm. ne ils sont pas rangés. Ils sont pas rangés, que ce soit au niveau du travail, que ce soit euh, partout. C'est-à-dire, c'est un déséquilibre total. Oui. Ils, voient, oui, ils, le prennent sur le sens voilà, de la religion ou un truc comme ça. Avant et maintenant, c'est plus pareil. Quatre femmes, pour du gérer, mais il faut en avoir. Il hein. faut vraiment en avoir. J'ai dit, même quand tu vas chez les Maghrébins, là, hein, là où euh, le Coran est tombé, ils sont pas dans des histoires de quatre femmes. De quatre femmes. Et ils ont plus Et pourtant, faut le affaire Calmez-vous. Vous le faites d'une manière culturelle. Parce que euh, dans la mesure où, euh, avant qu'il y ait l'islam ici, il y avait l'animisme. Et forcément, il y avait des histoires de plusieurs, de polygamie déjà. C'est intrinsèque. Je pense que c'est un. On mélange les deux. Quatre femmes. Période Bini je me dis que les hommes d'aujourd'hui d'une ko a assumer. Hmm. pourquoi parce que. vie chère. voilà. Hmm. Nous bi cher na. Hmm. ba pareil. assumer responsabilité. mais oui Les jigéen ñi ñoo nous di ba yeneen problème yoo xam ne nekk entre xale yi. Mhm. mais mag yu njëkk yi dañ daan am quatre femmes te dañ ko doon gérer nicement. parce que bokkul. voilà mais les mentalités ont changé. c'est ça changé voilà. la vie devient de plus en plus chère. voilà soo duggee ci ay deux trois quatre da ngeen di xaru rek c'est parce que vous êtes égoïste seen bànneex kese ngeen gis. Mhm. vous ne voyez pas que derrière euh, voilà les femmes sont en train de souffrir vous ne voyez pas que les enfants sont en train de souffrir c'est de l'égoïsme moi je trouve mais am na ñoo xam ne ne ay mag la yu fi nekk. nekk mhm. ay kilifa am quatre femmes di ko gérer d'une manière boo xam ne c'est pas identique c'est pas proportionnel. mais ku mhm. ci nekk yaa ngi def selon que ñu ngi tolloo du di am même niveau yi. Mhm. moi je me dis que boo demee ba signer polygamie. que da nga bëgg am deux trois ba quatre femmes bon gérer ce première femme si tu as les possibilités wala si tu as les moyens tu as droit que nga dem takki benen mais le fait que ngay abandonner ce première pour di dem pour dem deuxième abandonner ce deuxième. pour ils ont toujours une préférence. voilà des une préférence mënul clair bah parce que loxo sax. cinq doigts et, la première femme elle est lésée d'habitude c'est la première femme qui, la pauvre c'est la première femme qui est fatiguée imaginez le contraire mm-hmm. imaginez une seconde les hommes le contraire qu'on devienne polyandre, c'est-à-dire une femme qui a plusieurs maris. ça, existe dans certains peuples. Imaginez une seule fois. Vous, vous allez le prendre comment C'est-à-dire que vous allez devenir crazy, dingue ouais. on shooting shooting ça allait être euh. compliqué. man maay takk man maay mhm. non Je ça comment il fait les choses. Nous <laughs> ne xam pas ne jigéen nous sommes xol Mais <laughs> on est tellement satanique <laughs> que si jamais on avait cette possibilité là le monde n'allait pas faire ça ça ça ça. sa mhm. der dina yàqu bu parce que sax ñooy and naay tan de ndax dina tak kenn ki fassé ko ci semaine bi ci top ñeneen ñaar ñi may xalaat ma takkandoo leen ci même jour diko wax naan ko da nga stérile ah, waaw ah ah, ah di fayu dañuy fayu ah. dañuy fayu parce que combien de couples tu vois la femme n'a pas d'enfant et c'est l'homme qui accuse tu es stérile mais les gars oh vous pouvez être stérile aussi, hein, si aussi, vous savez pas donc on va se venger les mhm. prendre les traiter de stériles euh, euh, vraiment euh, des fois ñu a la ñibbil le temps qu'on

vous allez voir. C'est si dama lay tac takk la boo jour mariage vous ba dee on hmm. a ba je désiste. mais ça moi tu sais j'ai une amie Lord daf ko le gars a ramené soi-disant une famille. Mm-hmm. qui est venue waxtaan si ba ñu jàpp copine mais tellement elle s'est dit qu'elle allait se marier elle avait même donné quelques de ses de ses habits des trucs comme ça. Mm-hmm. ba on ne sait pas où est le gars on ne sait pas on ne sait pas Facebook une euh, femme militaire bu ñu wax ne que dafa xaru parce que dañ ko digon tak ah mais oui man ki ma lay wax oh, ni dañ ko dig ba samedi bi les gens étaient là-bas ils n'ont toujours pas vu la famille du gars toujours pas après je lui ai dit toi tu es naïve quand même parce que l'homme qui te donne, tu aurais dû t'occuper un peu qui mhm. est fan la ou wala qui lit. mais xam nga on est tellement pressé de se marier que quand on rek ñu jël la voilà hein. faut faire des enquêtes donc du coup il vient il te dit que le mariage il te mhm. dit ceci cela pour mhm. après euh, se volatiliser y a le la a consommer yéen consommer avant le mariage y a xaru parce que bu la dites ni non moi non j'attends j'attends et là il te dit oui je te marie tu dis bon allez finalement et il te bizarrement y a des situations nit yi dañ koy expliqué nga ni kii elle est bête wala na na ni mais ki kay dund rek am na ñoo xam ne ne que dañuy dem ba sëy ak seen jëkkër ba am ci ay doom ñuy doog a xam ne ne que seen jëkkër mosuñu dem kër famille woom xamuñu fan la jógee fan la soqee ko comme ki nga wax sa copine bii nii elle pas cherché à savoir waa ji fan la mm. jóge xamul kan mooy yaayam xamul kan mooy papaam moom daal moytu xale yu góor yi dañuy loué oto di loué veste di loué ay paax

que que la d'autres famille va se dire voilà et puis finalement euh, Magui va commander fële nga dem benn traiteur mu def la ginger be ak beñe yi nga ne leen jaru ngeen ni sol sen tenue sol len yere normal ñu ñew mu nek mariage bu normal ken fekk ne yoo tu es dans l'informel <laughs> tu n'es pas dans l'informel <laughs> C'est clair. Ouz Noreni Chang, lui, il n'est pas content du tout. Il dit il y a 1 500 000 francs, euh, 500 000 francs, 1 million marhala, je ne sais pas pourquoi je pense marhala. J'ai passé mon temps à parler khalis aujourd'hui. Il y a 1 million 500 000 femmes célibataires. Maintenant, que comptez-vous faire Est-ce que c'est ton problème C'est pas ton problème, nous on se gère. Ouais, on s'autogère. On t'a pas demandé tout ça. Mm. te loolu lañ ci xamul dañuy mayante suñu biir man bu ma damay may Fatim Fatim bu gisee daf may may ñuy may bintu waaw ah, xanaa neex na da ngeen di dugg ci ay affaire yoo xamante ne xamu non loo leen di. on leur a dit qu'on est tchollé. Eh, est-ce que voilà on vous a dit ça c'est-à-dire que les gens prennent décision oh oui nee na nous sommes désespérés on vous a demandé de nous aider. nee nañ dañu désespéré. Eh, on vous a euh, demandé sérieusement regardez nos teints. Mhm. est-ce qu'on a l'air d'être désespérés eh, <laughs> franchement sécurité pour nous quand même hein. mais non mais attendez mooy am na ñoo xamante ne c'était de l'audace. vous êtes audacieux hein. très audacieux on vous a rien demandé yéen gérer leen seen bopp rek seen life rek. voilà nous ñu gérer suñu life. voilà les hommes gérez-vous nous les femmes on se gère. nag euh, si vous êtes capable de prendre plusieurs femmes ok d'accord et de bien les gérer de la même manière. pas de kii sama deuxième moom et puis Fatim des fois ñu ñam ah. des fois deuxième femme bi dóor leen cour ba seen kanam xaaju kat xale góor yi des fois ñu ñam de. <laughs> <laughs> des fois ils en prennent plein la tronche hein <laughs> ah vous voulez marier quatre femmes Les femmes, di prenez pas des décisions pour nous on est assez intelligente pour prendre des décisions pour nous. Ne prenez pas des décisions pour nous, les hommes. Maintenant, si on vous pose des questions, si on vous demande des conseils, voilà, vous avez la possibilité parce qu'on vous l'a demandé. Mais ne prenez pas, ne vous mettez pas à notre place. Voir Diablol.

Oui. Enchantée, Sophie. Alors, on vous écoute, Sophie. bonjour. Bonjour, ma belle. Ah, ah sécurité enfin, pour nous. Enfin, quelqu'un qui appelle. Oh, Safi. Non, raccroche-moi ce, ce, petit Satan là. non, non, non, non, Fatim, non, Fatim, toi, je t'adore. D'accord. Oh, là, merci. Forget, hein? De hein? Ah, ah. Non, c'était oh. sérieux. C'était sérieux. Elle est insérieuse. C'était sérieux. Non, il y a plus petit piment. Petit Qu'est-ce satan gis ngeen de sama vraiment war na ma wax petit satan. Ah, atte leen ma. muy bës sama tank bi au fait film ni xam na ne je ne peux pas riposter parce que dafa sañ na ma dëgg Fatim oo dafa xaw a sadik sañ na ma dëgg film ni sëgg xool na sama tank bi dafa neewi sañ na ma dëgg moo tax film ni je fais très attention li may def ni ba ba wér nga xam ne boobu su ma kiiwee damay mëna daw mais fi mu ne nga xam ne mënuma daw te mu dëgg ma te ay talon la sol dafa xam may talon dafa dangereuse et très dangereuse. ndànk ndànk rek non là je gère je gère tey tooñu ma kenn bàyyi naa mag yi bàyyi naa shérif tey tooñu ma kenn. parce que je suis dama dama kii daal dama xaw a cuccap. surtout góor ñi góor leen. non banaa leen parce que lii lépp ñoom ñoo ma ko def ñoom Ezo ñoom Cheikh Tidiane Lay waaw parce que daanu bi ma daanu c'était c'était grave. waaw dafa mel ni ma buux. Massa, massa, <laughs> Allez, bon rétablissement. Allez, bisous, Safi. Bye bye. Bintou, bonjour à toi aussi. <laughs> bonjour à toi Bintou dafa xaw trop kii des choqué parce que vraiment ni ni ni wax ni mhm. ah, est-ce que nous ah, ñun bu les Gambie la dem et puis quoi encore <laughs> Ah, quand même, c'est l'heure de dire au revoir, les filles. Dites au revoir rapidement. Non, ça, c'est pas la peine de dire au revoir, t'as rien fait ici. Viens te dire au revoir. Ah, je me tais. d'élène hein. bisous, bisous, mes amours. d'élène n'est qu'à demain, Inch'Allah. Demain, demain, Nafisa, tu seras là demain Oui. lève L'air oui. Souvent beaucoup mais c'est mon deuxième tànk bi <laughs> dama dama fa nous ok d'accord bon bah demain Nafisa sera, <laughs> sera là donc demain <laughs> entre 7h et vous avez volé mon portrait et mon métier on t'a te l'a pas volé tu n'es pas venu on a fait le travail à ta place et on l'a très bien fait merci personne n'est indispensable même moi Ciao, ciao, à demain et tout à l'heure sur RFM. Comme de 14h à 15h. Voilà, merci Nafisa. Au revoir, ciao, bye.